Galaxy TV ya. bonsoir ñu ngi leen di nuyu ah, fii Thiès set Ngalandou Diouf ah, Ligue 2 ak division régionale aussi ah, cet après-midi nak. ñu ñëwaat à Thiès Stade Ngalandou Diouf pour benen final bu maga maga maga maga. mag a bu wara a dox ci diggante Guelwaar bu Cité Seigne Mansour ak Jalooré bu Arafat Amande ci ak suma af grand frère suñu le grand reporter Alpha 6 ak suma jigen Asseynou wujuf à ndaw bu mang euh, merci à Ndiaye euh, maa ngi lay nuyu euh, di donc comme nous avons Akron nous rek sommes ngi sur au stade de Diouf pour assister à la grande finale bi nga xam opposé à l'ICA l'ASC Dialoré à l'ica Guelwaar de la zone 1B de Doudou donc actuellement nag. Euh, euh, le parrain est là mais en attendant euh, le parrain dañuy y a y a quelques réactions ci ñi nga xamné donc ak ñuy la finale catégorie cadette a été remportée par à Dialoré sur l'ICA à Bokujom waaw à Dialoré a gagné l'ICA à en catégorie cadette donc il y a 3 buts à 1 donc. Ah, mu nekk victoire pour ah, Jalooré en catégorie cadette est-ce que Jalooré dafay def doublé comme ni a ah, Garga Mbossé defee ah wala déet loolu dinañ ci xam dara seen bu am naa yaakaar ne Guelwaar ñu ngi ñu ngi échauffé wu Jalooré aussi ñu ngi échauffé wu dafa mel ni l'arbitre de cet après-midi de cette finale mooy Mohamed Top l'excellent arbitre Mohamed Top. amna naa yaakaar ne mo wara arbitrer a arbitré final bi dox ci diggante Guelwaar ak Jalooré. Euh, waaw euh, Akran euh, comme niñ ko waxé rek arbitre yaa ngi échauffé wu des deux côtés aussi ñi nga xamné ño wara war a jouer la rencontre ñu ngi échauffé yu ñoom itam donc stade bi mu ngi commencé am du monde donc mu nekk final bo xamné ne yaakaar naa ñëpp ñu ko doon xaar parce que boo xoolee ASC Guelwaar c'est la première fois. Euh, mu au final euh, pour ce qui est euh, de l'ICA Jalloré xëy na temps yi année yi nga xamné ne lañu la ñu gëjoon na jël li nga xamné ne coupe Accran Ndiaye effectivement xam nga Dialoré gëjoon na jël gëj na jël coupe mais aussi ki nga xamné ne mooy amna am naa yaakaar ne moom mu a pour pour la première fois de son histoire mu ngi doog a ñëw final en finale Guelwaar mais Dialoré aussi tàmmoon na ñëw final mais. Ah, xaw na gëj a ñëw à final quand même Seynabou waaw ak comme ni mu ko waxee Jalooré euh, gëjoon ñëw li nga xam ne moo di final euh, cette année nag mu ñëw euh, fas yéene rencontré équipe bi nga xam ne moo di ASC Guelwaar mu doon équipe bi nga xam ne cette saison dafa prouvé et ak il y a Pipito l'ancien entraîneur de l'équipe de Diogo Montagne mon euh, moo équipe bi nga xam ne moo di est euh, un entraîneur bi nga été Yakarna, yaakaar naa équipe bu yor euh, final comme nous l'avons fait l'année passée en 2022 avec l'ICA Diogo Montagne effectivement c'est xam nga def ko l'année dernière ak euh, Diorgo Montagne mu yóbbu final malheureusement pour mom, euh, dafa ñàkk final bi euh, ci kanamu Nimzat donc loolu moo cette cette cette année-ci mu dem du côté de Gelawar, yor len pour la première fois de leur histoire mu jël a yóbbu ko en final mom ki nga xam moy euh moy ki nga xamné moy mooy euh, Pépito donc euh, ñu koy xaar nak nga xamné aussi amna yakarne amna final bu mak amna final bu mag parce que ASC bu mag a mag lay dajal. euh amna final bu mag ak Ndiaye euh, parce que fay euh, tase ak un autre entraîneur bi nga xamné ne né ken dotu ko euh, na tablé amuy le coach Gueye Tafa donc mu nar nek ñaar ñaari coach yo xamné dañuy tase tay fi ci stade Ngalandou Diouf donc mën nañ wax né tay finalu tay bi dina am du jeu dina am du spectacle wax deug yalla dina am de ambiance aussi euh, du côté euh, des deux euh, équipes. effectivement c'est xam naa ne dina am ambiance des deux côtés li ñuy ñaan rek que calme bi ñëwaat ci stade Ngalandou Diouf ñu dal pour les supporters ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seetaan ci finale bi donc ñu ñu ñu ànd ak dal rek ànd ak yar bu ko defee incha allah ñu mën a jouer finale bi ci Euh, mu jeex ci jàmm ñu joué ak ci fair play euh, am na yaakaar ne lool la ñu loolu la ñëpp di ñaan a cet après midi parce que euh, ki ñu tuddee final bi vraiment a mérité wul final am violence di ci am wala boog muy débordé wala muy yàqu seen bu parce que ku baax la muy Maxet Diop nekk na xale bu am yar nekk na bu xale bu am ay teggin. nekk na xale boo xam ne ku bëgg boppam la ku bëgg ku bëgg a tëngeej donc bésam li ñuy ñaan rek mooy ñu tàmbali ko ci jàmm mu jeex ci jamm en tout cas loolu ñuy ñaanal euh, ki nga xamne moy parrain wu euh, bëss bi muy maxit job parce que mom bésam mom dafa war réussir parce que euh, lu baax rek la xam lu baax rek lay def lu baax rek lay wax te yeneem yëpp moy que Tëngéej a développer Tëngéej dem ci kanam donc bëss bu rëy la bo xamne kiñ ko tuddé c'est un très grand monsieur muy Maxet Diop alias boy donc ñuy ñaan rek yàlla dugal ñu ci fête bi ci jàmm mu mu mu mu jeex ci jàmm bu ko defee benn jafe-jafe bañ ci am seen bu en tout cas loolu ñuy ñaan Ah, fii ca stade Ngalandou Diouf. Ah, waaw euh, Accro Ndiaye euh, donc euh, comme nous nga ko il y a le parent de cette journée Maudit. di. Euh, euh, Mahet Diop le fils euh, de père Alioune Ndiaye euh, moom nek le parent de cette journée mu donne loo xam c'est mérité en Accra parce que bu né nee Pakeboy mu nek un quoi, digne de son nom nek ko xamné da fay développer li nga xamné modi moo di fi investir ndax bu investir Tëngéej rek mën nañ wax né il crée de l'emploi donc ñukoy koy jaajëfal di wax né c'est mérité

donc xam naa dañuy delloo antenne bi rek du côté de la régie euh, la ñuy delloo antenne bi ba si kanam ñu dellu si à tout Sidi Diop fecc parce que gis naa fi ay magu démb mag ñi nag li leen di feccal xam naa ko grande finale entre les deux équipes euh, parce que ñaari équipe yëpp ku euh, ils sont entourés euh, de grandes personnalités ku ci les entraîneurs des deux côtés Tafa Gueye et ki nga xam ne Pepito. Pépito. mu nek final bo xamné té ngey ngi ñu ko doon xaar téléspectateurs yi ñu ko doon xaar ñi nek fi ci réew bitim réew ñëpp a doon xaar donc moo tax ñu am yaakaar ne mën na nekk final donc ñuy ñaan rek euh, calme bi yëpp dellu siwaat ci stade bi bu ko defee ñëpp dal pour que vraiment euh, ñu mën a ñu mën a démarrer fête bi mu jaar yoon donc calme boobu nag pour mu ñëw il faut que der yi jàpp si takk der nga xam ne ñoom ñoo fi ne euh, pour pour pour pour pour gérer suñu kaaraange donc ñoom it foog ñu bàyyi xel ci loolu jàppale ñu ci vraiment pour calme bi mën a ñëwaat parce que comme ñoom ñoom ñoo ñu war a sàmm ñoo ñu war a aar donc ñoom ñoo ñu war jàppale aussi ah, des fois ah, supporters yi parce que fête bi mo demee noonu supporter aussi affaire am day yëngal des fois donc il faut que nous comprendre ñu donc xamna naa ne seen na trop ñom sen liguey metti na c'est pas facile très difficile il faut que nous comprendre né ñom ak supporters yi ñoo bokk lepp ñoo bokk stade bi ak joueurs yi donc ñi ñaan rek à ah, jamm dox sen diggante muy takkadeer yi ak ñi nga xam ñoy ñooy supporters yi pour que vraiment ñu mën a à finale bi ci jamm ci sportivité ci fair play bu jeex ci jamm en tout cas loolu la ñaan seen euh, et je disais tantôt euh, que euh, Pacaboy a un parrain ou mérité il est accompagné du maire Hassan Kassé le maire de la commune de Rufisque Nord donc du profiter aussi si occasion bi di père le papa de Pakaboy Boy bi nga final ah c'est vrai euh, euh, Papa moom li mu dafa sax ne dañ koy sol xëy na ci final bi bi ñu koy jox dañu doon def émission du côté de de Guelwaar muy seetaan émission bi ànd ak suñu yaay Mère Sow donc su la yónni nga xam ne mooy rakku Papa Boy nekk un excellent def aaroona euh, nekkoon sanction la am mu am respecté seen décision di ko à sanction bi jeexagul ñi ñaan na ko xalé la xamné ne temps de jeu dafa soxla football dafa soxla ko mu mën reprendre ses activités mom Arona nek un excellent défenseur central té xamna né manqué na trop équipe bu AGEL bi ah bu bu nekk Chào xin Donc Accra pour le moment comme euh, ñu ngi euh, def le tout euh, pour ramener le calme calme sax amaat mais xam actuellement du mën a du mën possible ñu jël quelques réactions parce que les gens sont concentrés donc dañuy dem rek dañuy bàyyi ba ci kanam ba xaa gars yi dal après ñu ñëwaat. avant ñuy démarrer. voilà donc bu ñu joxee avant ñu joxe coup d'envoi bi. bu parrain bi waree wàcc ku def coup de joxe coup d'envoi accompagner ko national bu boobaa après xëy na yëpp dina ñëwaat et puis ñëwaat ñëpp calme. donc supporters yi dal calme takk der yi aussi dal calme ba defee ñu mën a euh, démarrer final bi ci jàmm seen en tout cas ñaan. borom bés bi. waxee Diop vraiment mérite. il mérite pas il mérite euh, final bu neex. tuddee voilà Maxet Diop bés bu ñu ko tuddee warul yàqu parce que yàqul tëngéej euh, jaxasewul tëngéej deful dara loo xamante ne euh, dañ koy dañ koy xeebe moom Maxet Diop donc ku mel noonu nag Paco Boy vraiment mérité na bésam euh, nit ñi ñëw ànd ak dal ñi nga xam ne ñoo yor sunu kaaraange aussi muy à la police nationale aussi ñu ànd ak dal pour que vraiment encadrer nit ñi pour que ñu mën a jouer final bi ci jàmm parce que loolu la borom bés bi a mérité muy Paco Boy loolu lañ koy ñaanal parce que boo xam ne loxoom set na ku baax

nek euh, bëss bo xamné day day ak dal and ak calme euh, ba pare am ambiance am spectacle ñu football final bu neex mu bëri ay buts aussi parce que loolu le mérite parce que biter bu mag mag la mom merci à Grand euh, comme dañuy wax une finale c'est une fête donc faisons la fête dans dans le calme et la sérénité et que la fête soit belle dañuy bàyyi rek la régie l'antenne ñu ñëwaat ci kanam ak suñu téléspectateurs yi nga xam ñu ñuy à travers la Galaxy TV Sénégal. hands. ñuy jóg parce que gis naa fi ay magu démb mag ñi nag li leen di feccal xam naa ko am ah, am ah, ah, si même si même si même si même si même si même si continuation boobu dañuy décorer papam parce que bu doon papam du dem. waa mais nag euh, Pape Alioune Ndiaye aussi vraiment bu ñu bëgg a jël pour moom te mère Sow kenn du moom yaayam mère Sow mère Sow xarit donc Ramna euh, parrain bi après dina Wati euh, parce que c'est lui-même qui va donner euh, le coup d'envoi de cette rencontre à Kwandiaï. Effectivement, Seinebou. Donc, le pour les Salamalek comme tu dis, entre les verts et blancs de Dieu et d'Arafat Seinebou. yi comme ni mu ko la waxee rek euh, sànq euh, parce que dañu am euh, un coach bi nga xam ne yaakaar naa ne équipe bu mu yor rek da ngay dem final muy Pepito donc Pepito nekk un entraîneur expérimenté ki nga xam ne bu yoree équipe yaakaar naa ne boo xoolee les changements qu'il fait mais ni kii entraîneur bu bu bu excellent la ak Ron Ndiaye. Pepito daaw lay yoroon. victoire cette année-ci mu jël euh, Guelwaar Guelwaar final mu yóbbuwaat final pour la première fois de son histoire donc loolu c'est c'est pas donné à tout le monde donc comme mel noonu da ngay un technicien hors norme c'est un technicien boo xam de très haut niveau waaye nag dafay dajeex koo ne jinne la momit muy Tafa Gueye. la ah, fa melni on va c'est est national qui va. ah bu ñëwee rek ñu ñu ñu ñu arrêté arrêté waaw voilà Tafa un excellent. Euh, Moustapha Gueye, qui a eu euh, à 600 titres de Yumbel. Un excellent entraîneur aussi, euh, Moustapha Le grand frère de, de Ousmane, euh, adjoint de à l'hymne national. Euh, Mais du maire de la Monsieur Iman Shah. Heru Est mu fi ki nga aussi Kassé Nord aussi eh, eh, am solo ah, délégation am solo ñu déglu national Nacional. 80, le numéro 85, nous avons Gorgi Diop, le numéro... 70, nous avons Khalifa Ababakar Diop. Le numéro 45, nous avons Kalambay. Ce sont les 11 de départ. Nous avons de touche. Nous avons Papa Ndiaye, le numéro 16. Mohamed Tidiane Nambang, le numéro 35. Le numéro 30, Bouba Faye. Le numéro 20, André Didjou. Le numéro 25, Bakari Sanya. Le numéro nous avons Mohamed euh, Demba Samba, le numéro 33, nous avons Djibi euh, Diané. Euh, comme entraîneur, nous avons Moustapha Gueye. bu et ñëwee ci Nous recevoir le numéro 16 le numéro 9 Ibrahim Thiam le numéro 6 Etienne Bendia le numéro 15 Papa Moumar Djouf, le numéro 8 Ibrahima le numéro 4 Gabriel Bendia, le numéro 14 Demba Diop, le numéro 10 Daouda Diallo, le numéro 13 Saliou Sissé, le numéro 11 Mohamed Ndion, le numéro 17 Albert Bidjar. Donc l'on a 11 départ nous avons Mansour Diaw le numéro 1 euh, Issa Bruno Diata, le numéro 12 le numéro 3 nous avons Abdou Massali le numéro 6, nous avons Louis Mané. Euh, le numéro 7, nous avons euh, Mohamed, Diop. Le numéro 18, Hassan Ali. Euh, le numéro 2, Seydina Ousmane Diouf. Comme entraîneur, nous avons Omar Chert Diouf. Nous Koham, Pépi To. Donc, c'est la composition des deux équipes en attendant. Donc, waouh, Alpha, qui est accro, dire réaction. Merci beaucoup. Voilà. Euh, d'avoir la réaction des, deux entraîneurs des deux côtés. à euh, celle de Dialoré d'abord avec mon ami et frère Moustapha Gueye. à celle de Dialoré d'abord de mon ami et frère Moustapha Gueye qui a eu euh, l'année dernière sa sixième trophée à zonal avec saint chibi de, de Cette année-ci, vous préféré, de nous retour au Bergaï, ah pour euh, jël Jaloore andiwaat ko à final euh, te Jaloore xawoon na fa gëj tuuti Tafa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ak coach euh, nga indi Jaloore en final face ki nga xam ne mooy Guelwaar te sa te sa frère yor ko mooy Pépito bi nga ñëwee ba ci stade bi ban yëg-yëg nga am coach. sant yàlla d'abord parce que moom moo ñu lii moom la moo ñu indi final fii ku mën nekku fi ku gën a aay newu fi. yàlla dimbali rek moo si moo fi ne yàlla nag bu ñu dimbalee ba ñu ñëw ba final daf dañ ko war a sant ñaan ko mu may ñu ñu gagné Pépito nag c'est mon jeune frère c'est mon frère moom du lay bëgg la trop sama frère la xarit la bëgg gi ma bëgg xam naa ko bëgg gi ma bëgg nu ko raw laa ko bëggee ay ay ami lañ kon donc euh, ku si nekk yore équipe indi ko final euh, ñu nañ ko jouer parce que bu ñu ay joueuram xoolee si moom samay joueur xool si man si fair play lañ koy joué bu dee ay supporteram xool nañ si moom samay supporter xool si man fair play lañ koy joué parce que sànq ba léegi maa ngi calmé samay supporter pour ñu bañ a dégénérer te moom tamit xam naa ni de de son xam naa ne loolu parce que ñaari entraîneur la xam ne xamuñu violence li ñu xam mooy football football bu rafet la xam kon donc euh, gëm naa ni tey public bi déplacé wu ñëw stade Ngalandou Diouf euh, waaw kontaan lool parce que dinañ gis ñaari équipe yoo xam ni dinañ football que le meilleur gagne te meilleur bi yàlla nekk ñun. jërëjëf merci beaucoup Dafa donc euh, xaaral ma jéem xool de l'autre côté mon ami plutôt l'entraîneur euh, de de ma jéem am euh, réaction rek pourquoi pas Pépito voilà l'entraîneur de de cette équipe de Guelewar qui a été avec euh, Giorgo Montagne l'année dernière, Yo en finale. À cette année-ci, a du côté de Gelawar, mon frère, à Pep Manglanou. maa ngi laa fay Accra. booy jàkkaarloo la caméra bi gars yi xool la parce que bi ñi ne ñi ci ci ci Sénégal ak diaspora bi partout dans le monde ñëpp a lay seetaan ci Galaxy TV Sénégal Pep maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Accra. Pep bi nga indee équipe bi ba fii fu mu ne ban yëg-yëg nga am. kontaante parce que bi may génn sama kër di ñëw bi équipe bi di génn di ñëw li ma gis ay maire yu génn di jooy ay paa yu génn di jooy loolu c'est c'était émouvant te nekk na loo xam ne daf ma marqué ma marqué. léegi euh, sa sa frère moom laa jël léegi nee na ma Pépito lu ma bëgg rek bëgg naa ko lu ko raw te respecté na ma jox na ma cër te samay supporters bu ñu xoolee si man duñ yëngal ay supporters am bu ñu xoolee si moom duñ yëngal dinañ joué match bu neex joué ko si fair play nañu xool ci man ak Pépito parce que ay frère la. loolu laa wax léegi ci liñ ki ma doon interviewé nii dama ne supporters yi nañu xool maax Tafa ñu ngi kottante ñu ngi kaf ñu ngi ñu war a xool exemple bi su ñun ñun on est bien football amul animosité ko foo la kaf ak reetaan nañu ñëw ñu fo ñu kafré ki jël victoire bi keneen ki tàcc ko ñu dem loolooy football. léegi coach kon kon bonne chance. merci. jërëjëf mon frère jërëjëf donc mo xëy na voilà est-ce que jéem a donc euh, mon frère maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay ak magu penc waaw chef de penc chef de penc oui ziar naa la bu baax delloo ziar delloo ziar ak Grand Ndiaye gis la nga àndaat ak sa sa jeune frère le maire Assane Kassé donc mu nekk sa mu nekk sa lépp fuñ ko gis-gis na fa ngeen ñëwaat ci bés bu rëy boo xam ne euh, président Doudou Gueye di finalam mu duppee ko nag seen jeune frère aussi à Makhète Diop bi ngeen ñëwee ba ci bés bi ban yëg-yëg nga am waaw am nañ yëg-yëg boo xamante ne vraiment du dul contenté vraiment parce que ki nga xamante ne mooy Makhète Diop présider final bi dafa nekk euh, collabo collaborateur avec monsieur le maire Assane Kassé vraiment nekk euh, frère am ba tax na bi mu ko yëgee euh, Maxet Diop yónnee ci moom xamal que ne finale bi mën nañ ko tudde lépp lu mu jàppoon da ko bàyyi tey pour ñëw ànd ak moom assister finale bi vraiment mu nekk lu rafet loo xamante ne vraiment ñun dañ fi nekk ci dëkk bi. <laughs> Ah, àndandoo ak ñoom pour liggéey dëkk bi parce que Maxet Diop euh, li muy def ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko Maxet Diop li muy def ci dëkk ñëpp xam nañ ko mu ñëw aussi ànd ak euh, frère am mbay ñu nekk ay jeunes yoo xamante ne dañu nekk ci dëkk bi di fi def lu baax di xool développement Rufisque ñu ànd ci euh, di ko taxawal vraiment bu ñu ñëwee fekk maire bu mel ni le maire Assane Kassé ñu ñëw ànd ak moom vraiment nit ñi dañ ci kontaan parce Euh, xale yu am ambition lañ bu ñu ñëwee àndal ak maire Assane Kassé vraiment nit ñi dañ koy rafetlu kontaan ci vraiment di leen jappalé di leen ñaanal yalla lepp lu ñu euh, sumb ci ci suñu borom jappalé ba ñu yeggali. waaw jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup donc euh, voilà donc je vais avoir je vais je vais essayer d'avoir la réaction pourquoi pas du maire voilà pourquoi pas. monsieur le maa ngi leen di nuyu ma am seen réaction rek monsieur le maire maa ngi laa nuyu. maa lay fay encore. mais monsieur le euh, ma gis la nga ànd ak nga ànd ak euh, Boy sa jeune frère euh, gunge ko ci bés bi bi nga ñëwee ba fii ban yëg-yëg nga am. waaw contentement un sentiment de fierté et de contentement parce que comme ni ma am habitude di ko waxee kii di Paco Boy suñu rakk la mais dañu fier ci moom fierté bi ñu am ci moom mooy gis nga stade bi nu mu leeree c'est grâce à Paco boo demee fële ci Youssou Mbargane li fa dess c'est Paka Boy nga dem fële ci juuti euh, ba c'est Paka Boy nga dem fenen c'est Paka Boy mo na def lenen nek fenen nek ci lenen mais il est là il est avec fisc, il est avec le fisc quoi motax bima waxé dafa bëgg ma dafa bëgg ma ñëw ci final bi j'ai pas hésité dama ne ko dama ñëw ne serait-ce que pour la venir. mais yow it da nga nek un maire très jeune aussi maire bu jege sa askan bu jege sa jeunesse aussi euh, monsieur le maire loolu moom ñëpp a ngi saluer lu lu ñëpp di rafetlu la yow tam nga ñëwee sax parce que jege nga askan wi jege nga sa jeunesse te am naa yaakaar ne loolu mooy sorol mais loolu mo war parce que si un maire comme euh, ni nga waxé un jeune maire mënuma détaché avec la jeunesse motax tax je suis là prêt à les accompagner à chaque fois. même bu dul moo mën a lu ma mënul joxe sama présence incha allah mu leen koy jox. boobu sax a gënal ñëpp. waaw rek macha allah yàlla na yàlla defal la jàmm jërëjëf. voilà jéem a jéem a am peut euh, après la réaction. Euh, maa laa fay bu baax. waaw mais mon frère sa bés bi nekk bés bu rëy ñëpp di la ñaanal yàlla yàlla def si jàmm di nga ñëw bari yëg-yëg population ñuy feete football xam na ñi ko commencé woon tey ñu yàlla ñuy def ñu koy eggal si jàmm donc bëgg waaw. wax ah paa bi rafetal na leen bés bi de jërëjëf. final ah, muy kenn la mooy jaloore ñu am yaakaar ah, dinañ am ah, final bu neex a neex waaye nag di jaajëfal bu baax a baax voilà di a baax kenn tey moo ñu solal muy papa papa lu ñu Sow ah, ñu ngi leen di wax ah, jërëjëf jërëjëfati voilà jërëjëfati ah, ndaxte vraiment teranga yi rafet na suñu doyen suñu papa Papa Alioune Ndiaye Kane mooy maire Sow ndaxte tey teranga bi nga xam ne moom nga ñu jox ah mon euh, vraiment di li euh, la retransmission entre de cette finale que ah, parce que euh, xam le parrain de la finale donc le si kenn mooy Papa donc ah donc calme la final bi ah, ñu gën a xam si ah, Paga Boy mo ndax délégation bu euh, rëy rëy ah, ñëw euh, président li xamné xam ne euh, la finale de la zone 1B di président Doudou de si diggante ak xam ne mooy ASC Guelewar ki xam ne mooy ASC Jalooré donc merci merci encore une fois ki xam ne mooy Papa Alioune ndjay donc akran ma ngi tollu di nuyu ki xam moy mooy suñu Papa Alioune ndjay Ahmed Sow bi nga xam ne vraiment ñu ñu defal teraanga yu rëy ak ah, Akra Ndiaye. effectivement ah, di nuyu passage. waaw ngi lay fay Alpha. di wat suñu ah, suñu téléspectateur ay ànd ak ñun ci rew mi ak ci bitim rew nuyu won nañ leen tout à l'heure ñu nuyuwaat leen parce que ça fait vraiment plaisir. parce que à chaque fois dañuy ànd ak ñun télé yi bari nañu mais ñoom ñu lañuy top Alpha donc loolu nag ku la koy defal amoo fayam donc ñu leen di wat bu baax di kontaanaat ci ñoom di ñaanaat yàlla rek Alpha li ñuy bëgg a tàmbali muy final bi ñu joué ko ci jàmm mu jeex ci jàmm am spectacle am ay bi am ambiance ba paré euh, té ben ben ben problème du si am après match bi pendant match bi ak après match bi en tout cas loolu ñuy ñaan parce que ki ñuy tuddee bëss bi vraiment loolu le mérite muy Paco Boy di nuyu papam di nuyu euh, Pape Alioune Ndiaye papam di nuyu yaayam aussi mère waaye di wax Pape Alioune Ndiaye ne ko kontaan bu baax a baax a baax parce vraiment ni ñu soloo nii macha allah euh, stade bi ñëpp ñu ñuy laaj kan moo solol donc ñu wax ne sunu papa moo ñu solol Pape Alioune Ndiaye solol ma man ak yow mère Sow ah, solol ki nga xam ne mooy mooy Seynabou waaw voilà parce que euh, Pape Alioune nag dafa bëgg a jël végétariat gi yëpp mhm. donc ñëpp moom la wax alors que lépp mère Sow dans quelques saisons, on a entamé euh, euh, la rencontre, euh, les 45 première minutes de la rencontre, et que les de on a ramené à on a ramené à moyen blanc-rouge, à attaqué quand il à moyen

Ah, on va essayer maintenant de chercher euh, l'assistant à numéro de son nom. Le quatrième arbitre, euh, c'est euh, Kenobay, le fils du doyen Pambay, que nous saluons au passage. Donc dans un moment ou l'autre, l'arbitre Abou Kane, moyen Mohamed Totop va donner le coup d'avoir euh, dans la première période de cette finale entre l'AIC Dialoré d'Arafat et l'AIC Delaware euh, euh, de Cité Servansoir. Donc, d'un moment à l'autre, à Nyawa Dialoré, à la première euh, période. Ah, voilà, je l'arbitre Mohamed Top. Voilà, il t'a rassuré, euh, Soule ah, kel mooy ah, moo amee toog ah, mu ngi defaraat li xam ne mooy Samoon avec les supporters deux côtés ñoo nekk du côté de la tribune découvert boo xoolee à gauche

partie euh, ici au stade Ngalandou Diouf euh, sur la ronde finale euh, qui oppose l'ICA Dialoré à l'ICA Gelawar. donc, match B commence. donc, à Kronyaï, match B commence entre Gelawar et Dialoré donc, Dialoré sont habillés en rouge et blanc. Euh, du côté de Gelawar ils sont euh, habillés en vert et euh, blanc. donc, c'est parti, la balle en possession avec l'AIC Dialoré. Attention, la tête au-dessus de la barre transversale des camps de l'AIC Gelawar. Ah c'était l'attaquant, le grand buteur de cet AIC Un excellent attaquant, Caro, donc du côté de Dialoré. Ah, ñom ñoy attaqué quand ils jëm du côté de la SEC Ndargondaw ñu ngi jouer avec euh, un système de 4 défenseurs derrière 4 quatre milieux de terrain en position de l'urgence avec euh, deux attaquants donc 4-4-2 euh, le Jalooré di jouer ah, ñi nga xamné ñoy ñooy dañuy jouer système à 4-3-3. Un système de jeu avec euh, quatre défenseurs derrière, trois milieux de terrain, dont un Ben Sentinel devant la défense un ñaari milieu à deux côtés et xam ne servir euh, trois attaquants à devant donc on a am naa yaakaar ne dinañ am opposition boo xam ne ah, dina am des deux côtés parce que à ah, deux équipes joueuses lañu ah, milieu terrain Dialoré, dañuy jouer milieu terrain Guelwaar dañuy jouer li ma jaaxal nag Dialoré, Jalooré ñoom ñooy à Guelwaar ci milieu terrain parce que quatre milieu terrain lañu contre trois de Guelwaar à Sénébou. Euh, exactement à Euh, donc euh, et c'est parti euh, la balle est en possession avec l'ASC Guelwaar waaye dafa mel ni y a le gardien de l'ASC Guelwaar qui se trouve euh, par terre ici euh, blessé euh, donc il y qu'est-ce qui se passe avec lui donc du fait, la première rencontre c'était le la finale de la catégorie cadette parce que gisuma ma mu amee contact ba daanu gisuma fu mu amee contact xëy na affaire la mais euh, bu maytuwul bu amul chance trop euh, Mohamed Top l'arbitre central euh, bu jógee dina ko jox dina ko defar dina ko jox un carton jaune wala boo amee chance mu mu avertir ko verbalement parce que dañu koy téré légui nga tëdd ci terrain bi noonu wala nga daanu donc jël temps bi te fekk amul contact amul dara dara taxulaa daanu donc ñom aussi dañ ci jël ay euh, ay sanctions yu sévères donc bo joggé rek en général arbitre daf lay jox carton jaune à cette fois ci nak mo xamé top man nak ko avertir verbalement rek bàyyi mu jàll mais xamna né bu ko defaté man bu maytul daf koy jox un carton jaune à Sénégal. waaw Kron Ndiaye euh, donc en attendant euh, les sapeurs pompiers la Croix-Rouge. euh, ñu ngi xool la euh, koy xool euh, Euh, je disais tout à l'heure que la première rencontre, euh, c'était la finale catégorie cadette euh, de la zone 1B qui opposait l'ICA Dialoré à l'ICA Bokoudian. Oui, l'AIC Dialoré a remporté par 3 buts à 1. Donc, en catégorie cadette, l'ICA Dialoré est championne zonale de la zone 1B de la saison 2023. Attendons de voir la fin de cette rencontre pour voir si euh, Dialoré euh, va faire un doublé ou si euh, Gelowar va, va obtenir son, sa première coupe zonale cette année en 2023. Donc Dialoré mon gagnant en catégorie cadette. Est-ce que, hein? est-ce que Dialoré va faire doublé ou pas Attendons de voir. Là, le final, là, la mais en attendant à Sénébou comme tampon bi dafa am euh, le gardien bi da de a ah, mu ngi tëdd ñu ngi koy faj war ñu mën a ah, nuyu nos téléspectateurs ah, ñi ànd ak ñun ci Galaxy TV Sénégal ci réew mi ak ci bitim réew ñu ñu dem du côté de Guelwaar xam naa ne jombul ne waa Guelwaar yëpp ñu ngi taal seen télé. Euh, toog tranquillement ci seen salon euh, di di seetaan euh, Galaxy TV Sénégal di seetaan seen doom yi ñu yónni ca stade bi yàkkamti leen te di leen xaar muy waa Gelawaar donc ñuy nuyu waa Gelawaar yëpp di nuyu góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ndaw ñi en tout cas képp koo xam ne yaa ngi bokk Gelawaar rek di ñu seetaan à travers Galaxy TV Sénégal. moo xam nga ne ci réew mi wala bitim réew ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yow waaye euh, Seynabou fàttewuñu ñu waara fat aussi nga xam ne jaloor fa la ne xam naa ne fi mu ne euh, amatuñu jàmm amuñu salaam boo demee maire Ndiaye euh, nga xam ne mooy maire Oumy Ndiaye maire Mimi Collé a Diop xam naa ne maire aussi maire Ndeye Wali Thiam jombul ne ñoom ñëpp ñu ngi toog di seetaan ki nga xam ne mooy Ndeye Cheikh Ndiaye moom xam naa ne mu ngi seetaan ak waa këram ànd seeg papa Mbaye papa bu ndaw bu ndey Cheikh Ndiaye ah, moom it xam naa ne ah, xaritam ñëw na onge waaye comme moom ñëwul xam naa ne mu ngi seetaan match bi donc ñuy nuy Pape Cheikh ah, papa mbay bu ndey Cheikh Ndiaye bu baax a baax di ko bëggee di kontaan ci moom waaye aussi ah di nuyu Ayta Ayta bu ndaw aussi ñu koy nuyu di nuyu Ayta bu ndaw di nuyu faama Fama mbay Ah, depuis Arafat nga xam ne ay xale lañu ah, sama kër la ñuy nekk mais xam naa ne comme ni ñu ñëwee stade ñu ngi seetaan match bi waaye fàttewu ma nag ah, ñi nga xam ne ñooy waa parlement bi muy Rokhaya Ba ak ki nga xam ne mooy Aïda Diallo di nuyu aussi ba depuis Arafat waaye ki nga xam ne aussi mooy madame Sall. ah moom it fàttewu ñu ko di di soxna si euh, Pape Sall nga xam ne mooy suñu bilaal donc ñu ni madame Sall di nuyu waa Arafat yëpp xam naa ne fi mu ne jaloore euh, Seynabou ñëpp a ngi seetaan Galaxy TV Sénégal pour euh, vraiment di supporter ki nga xam ne mooy ay ASC Jaloore di leen pousse xëy na vers la victoire mais match bi mu ngi doog a tàmbali ndam demagul ndam diggagul waaye aussi di baral nuyoo nag sama madame. sama soxna bu baax a baax Khadija ma ngay nuyu di ko wara voilà madame Ndiaye di kontaan ci moom bu baax di nuyu Ousmane ak Omar sama ñeneen ñaari domi yi ñoom it ñëwuñu parce que dañu guddee wàcc xam naa ne ñu ngi seetaan à travers la galaxie ci Sénégal à Seynabou waaye maman Anna à Cissé depuis Castor Fat Ndaw aussi à Chéri Charlemagne borom ceeb yu neex yi moom it ah, ñu koy ñu koy bu baax di kontaan ci moom di nuyu ah, sunu yaay nga xam ne mooy yaayu Pam Doy Mère Ndiaye ajaratu ñu ngi kaa nuyu bu baax di nuyu madame madame ah, Pam Doy aussi ñu koy nuyu soxnaam di nuyu aussi Ousseynou le jeune frère de Pam Doy nga xam ne mooy sama tailleur lu mu daggul baaxul Ousseynou di nuyu aussi soxnaam en tout cas di nuyu famille aussi Amar muy euh, yaayu euh, Modou Amar papam ak eh, madame Amar nga xamne ya yaa Seyda xam ne momit mu ngi sol maye jaloorem di ñu sétane nek ci salon tranquillement di sétane eh, Galaxy TV senegal ñuy nuyu madame Amar di nuyu eh, a domam di nuyu aussi mam Soxna ñom ñep xamna ne ak famille Amar yëpp fàttewu ñu aussi Papa a Papa Amar ñu gën ko xam si Papa nar borom Touba daru khodous cosmétique momit ñu nuyu soxnam a toj nga xamne ne bi mu joggé Touba ak légui ñew sey si yagul donc madame Amar ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di nuyu wa Arafat yep di leen bëggé di ci bu Diouf merci à Kondiaï. Euh, donc, euh, le joueur euh, s'est levé. donc, la balle est en possession avec l'AIC Gelowar et c'est parti avec. Euh, le défenseur euh, central mu à gauche jox euh, le numéro 5 qui tente de passer le numéro 5 il fait une passe au niveau de l'entrejeu la balle a été repoussée par le capitaine de l'AIC Gelowar donc touche pour Dialoré avec son numéro 75 récupération du côté de Gelowar attention avec le numéro 13 qui tente de passer toujours le numéro 13 et la balle sort en touche en faveur de l'AIC Dialloré a toujours euh, joué à euh, part le numéro 75 et c'est parti Djornoko euh, le gardien Moudekale à gauche Djorko son défenseur central attention la passe au niveau de l'entrée oh, arbitre bi la balle est maintenant en possession avec l'équipe c'est parti avec euh, le numéro 5 euh, qui fait une passe. Euh, récupération du côté de Dialoré. Mourlon Seco. Wagelowar récupère la balle. Il tente de passer. Il le réussit. Attention. Toujours Wagelowar. Ballon repoussé par la défense de l'AIC Dialoré. Wagelowar récupère la balle. C'est maintenant avec le capitaine. Wad Diallo récupère ko une passe en profondeur attention à cette balle il tente un tir et ça passe au-dessus euh, de la barre transversale euh, des camps de l'AIC euh, Guélowar. Attention ah, à cette équipe de Guélowar. Il y avait une opportunité pour Khalifa. C'est bien parti pour Khalifa. L'attaquant de, de Dialoré. nga vraiment Ali Khalifa a tenu à Seynabou Amna Yakarne. Euh, Khalifa waru koo parce que final la te final nous que ko joué qui a gagné donc boo amee opportunité bu mel Khalifa Khalifa dafa waroon euh, am concentration donc day jël le bal bi Donc rek da koy jël jarul mu donc amoon occasion amoon opportunité vraiment double bi parce que c'est c'était une occasion nette ah, pour l'équipe de Diallo est-ce que Diallo du ko attention ah cette balle attention il tente un tir euh, ça passe à côté euh, du premier euh, poteau. Attention Seynabou, ce match est lancé, ce match est parti pour être un très bon match, de football. lancé à Kroniaï. Ah oui, un match de haute intensité, un très bon match de football, très élevé. mais Oumoul Ndaw nee na kan moo ñu habillé suñuy blouson baax le papa de Papa Papa Al Papa Alioune ak maire saw ñooñu solo la senabu mais senabu mom la lay wax léegi Khalifa limu raté ni Ils mu raté ni waru koon raté Seynabou parce que bimu ko raté automatiquement da nga gis réaction immédiate bu euh, bu équipe bu euh, Guelwaar bi aussi ils ont un excellent attaquant qui est très puissant qui est percutant un très bon buteur aussi qui a failli marquer qui a failli marquer donc attention à, la défense de, de Dialoré, mais attention aussi à la défense de, à de parce que à, si final en tout cas à défense de Dialoré il y a ay clients qui xam ne duñ xamuñu fan lañ leen di ah, waaj aussi défense bi am nañu ay clients qui xam ne xamuñu Waouh, lañ leen di yàkkale euh, euh, euh, donc le match actuellement match bi un nañu wax important ubbeeku parce que ñaari équipe nek yaa ngi puus euh, pour amdara. Euh, donc euh, Guelewar vient d'avoir une occasion. mais Seynabou dañu am dañu am ñaar ñu ñu andal tay. waaw kenn ki mooy. mbay Fama mbay Fama Diop nga xam ne mooy président bu euh, bu bu Jaloore moom sunu parrain la euh, yor euh, kénkaayiri bu mag a mag a donc mbay Fama moo moo moo ñu gunge tey ak Pape Pape Seye aussi nga xam ne commerçant bu mag la yor alimentation générale marché central bu Tëngéej képp ku bëgg a ravitaillement ah bosam moo gën a wóor ah bosam moo gën a moo gën a neex donc muy Pape Seye ah moom it ñoom ñaan ñëpp ay doomu ay doomu Arafat la ñu seenam donc di leen jaajëfal donc tey euh, yaakaar naa ne euh, waa Jàlloore euh, ñoo tax ngeen am la ce match en exclusivité ndax ñoo ñu gunge ñooy suñu ay partenaires donc ñu ngi remercier di leen jaajëfal. Euh, Boubar. Et c'est parti. Euh, ballon maintenant en possession avec euh, l'équipe de Guéloir. Moudéga Balbi. Attention, la tête du numéro 15. ballon récupéré par l'équipe de Guéloir. passe Passante Balbi au niveau de l'entrejeu. Attention. Ballon repoussé par l'équipe de Dialoré. Attention sur cette passe. Attention à cette balle. Et la balle a été repoussée. Attention la belle couverture euh, de la défense de l'ICA Guelawar. C'était bien parti. Hein. C'était bien parti. Mais malheureusement, la balle a été contrée hein, par le gardien de but euh, de l'ICA Guelawar. Ah, euh, c'était encore chaud hein, pour la défense de Guelawar. Il faut qu'il fasse attention, c'est match

Euh, dafa blesser Watt parce que dafa am contact avec euh, le joueur euh, donc actuellement ak Ndiaye ñaari équipe yi xam nga xam nga Jalooré mooy meilleur moy meilleur attaque bu zone ah non non non mooy meilleure défense bu zone bi encaissé gul but Attends pour moi Qui nga xam ne mooy Guelwaar mooy meilleur attaque bu zone 3 trois matchs la joué dugal six buts mais mais mais kon meilleur attaque bi mo dajé ak meilleure défense est-ce que la meilleure attaque bi day day la meilleure attaque am dugalaat est-ce que la meilleure défense bi day confirmer meilleure défense am ba euh, meilleure attaque bi Dougal à Sénégal. Euh, euh, donc la balle est maintenant en possession avec à Guelwaar. Euh, ballon dégagé au niveau euh, du rond central et la balle sort en touche en faveur de l'AIC euh, Dialoré. touche pour Dialoré. C'est parti. Récupération par Alifa. Ballon poussé, récupéré par l'AIC Gelawa. Attention, Wadialoré récupère la balle. Ils sont en train de faire on touche euh, maintenant en faveur de l'AIC euh, Dialoré. Et c'est toujours le numéro 75 euh, qui va jouer le coup Et c'est parti pour l'ICA et c'est le numéro 5 qui a joué euh, la touche. Euh, son numéro 8, euh, Mourlon Seco, attention, récupération du côté de Dialawé attention à cette balle. Balbi, attention, toujours Dialloré, récupération toujours du côté de Dialawé qui est en train de pousser. Il fait la passe, djernoko Khalifa, ballon avec Khalifa. Attention, attention, et la balle a été repoussée par la défense de l'AIC à récupération du côté de Guéloir avec son numéro 13 qui tente de passer. les la passe au niveau de l'entrejeu. Et la balle a été repoussée. Relance directement dans les bras du gardien de but de l'AIC Dialoré. Il y a le joueur de Guéloir qui se trouve par terre. Il s'est blessé. Alors, nous remercions votre euh, Business xamné moy euh, euh, le président de la SC Dialoré le jeune président. My business. ah oui ah oui Mbaye Fama job. Ah, ah, nga xamné ah, vraiment lepp luy carreau ak plomberie boo ko soxlaa xam mo ci gëna si gën a gaaw Seynabou lépp lu jëm ci walu plomberie ak ak carreau my business à ci gëna mo ci gëna gaaw donc kenkaayri baa ngi nekk fi ci rond-point HLM bi boo génnee ci sangala Galandou rek juste à ah, mon sa droite avant ngay point bi à ah, à ah, business à moi à mooy femme, Fama job le président le jeune président de la Jalooré à à mon moment match pour que nous mën de transmission, retransmission bi ànd ci frère à nga xam ne Pape nga à borom Saliou à business tamit nga xamné mom moom euh, mu ngi yor euh, alimentation générale bu maga mag marché central bu Tëngéej yorat benen euh, fi ci HLM mu jàkkaarloog terrain de football bi ak monument Pape Cheikh Pape Bouba Diop donc ñu leen di remercier bu baaxa baax ci ñoom ñaar ñi nga xamné ñoo tax ñu mëna am retransmission en direct bi ñu may ko suñu téléspectateurs ya à seen Et merci à Krondiaï, merci à Abdoulaye Nik pour cet éclaircissement. Néna Gelawar, 7 buts à le double contre beaucoup et deux contre Louis Salam Louis 7. Donc, euh, et c'est parti, euh, la balle est en possession avec euh, l'AIC Dialoré sur ce dégagement du gardien au niveau du rond central. Récupération par le capitaine de Guélawar. Kalé à droite, à gauche, donc son numéro 13. Et il perd la balle et ça sort en touche en faveur de l'AICA Dialoré. donc euh, touche pour Dialoré. Euh, euh, l'arbitre siffle une faute en faveur de l'AIC Dialoré. C'est toujours le numéro 75 euh, euh, qui va jouer euh, C'est maintenant avec le numéro 65, Mamadou Ndoye. Attention, attention à cette balle. La balle a été repoussée par la défense de l'ASC Gelawar. Toujours avec le gardien. Attention. La balle repoussée par la défense. Attention à la défense de l'ASC Gelawar. Ah oui, Nugui paniqué. C'était pas, prudent de la Ah oui, c'était pas prudent de la part de cette défense de, la part du gardien aussi. Ces sorties euh, ne sont pas bonnes. Le gardien de l'ICA Gelowar, il faut qu'il fasse attention à cette attaque de l'ICA euh, Djalori Ah oui, c'est deux attaquants euh, avec qui sont... Khalifa et Karombaï. Et Caro. Allons en possession avec euh, l'ICA euh, Gelawar c'est maintenant avec euh, le gardien de l'AIC euh, son défenseur euh, Moudega Balbi. Récupération du côté de Dialoré. Attention à cette balle avec le numéro 85. La balle a été repoussée et ça sort en touche. Ah, c'est depuis, depuis Pondoy. Voilà. Un excellent milieu de terrain qui a beaucoup d'expérience, Pipondoy. Ancien de, de Lebougui, ancien de, de Dego de Santiago. Et c'est parti. Ballon avec l'AS Galawar. La balle sort en touche. Union par l'assistant numéro 1. C'est maintenant en position avec euh, l'AIC euh, Gelawar et c'est parti. Euh, la balle a été repoussée toujours par le numéro 75, Mamadou Abdoundoy. Et ça sort toujours en touche pour Gelawar, joué par le numéro 5, que le capitaine. Il tente de passer l'arbitre central siffle une faute en faveur de l'AIC Gelawar sur le numéro 5. Le numéro 5. Hara nous, merci à nos partenaires. Nos partenaires. Euh, donc, merci à, nos partenaires Sainte sérigne Saliwa Business, 3SB. Euh, donc euh, du côté du marché, ah, central. Euh, central. Bah, pareil, avec, avec, HLM aussi. Avec HLM. Ah oui, en face donc, terrain, terrain HLM. Voilà donc merci. Euh, donc qui est notre parent d'aujourd'hui donc lépp képp ku bëgg ku bëgg ravitaillement rek. bu baax man nga yem foofu bu HLM nga dëkk man nga yem fii ci biir HLM bu dee en ville wala jokkul man nga dem bi nek ville parce que mu ngi nekk ci euh, ci marché bi nga xamné euh, ci ci marché central bu Tëngéej nga melni kuy dem marché ginaar euh centre commercial bu dem Labé Ba nga xamné centre commercial Rasoul la tudd léegi donc fofu la ne en face. donc mu ngi noonu bo bëggee revêtaay donc da ngay dem fofu yomb na te sel na donc et c'est reparti là euh, par la imposition avec euh, l'ASC euh, Guelewar sur cette touche la touche pour euh, Guéloir. Et c'est euh, le numéro 5 euh, qui va jouer la touche en faveur de son équipe. Et c'est parti. La balle a été repoussée, repoussée encore. C'est que, c'est que c'est un problème. problème mu Guéloir, défense bi la défense bi. ñoom mën nañ dugal ay buts mais dañuy encaissé. dañuy encaissé nga boo seetloo sànq ba léegi ñu ngi may opportunité. Ah, attaquant voilà ñu mën a dugal attaquant Jalore ñoom ñoo amagul ah ñoom ñoo amagul efficacité rek mais bo ba légui dialoré mu ngi leen di may opportunité ah, dialoré rek leen di may opportunité buñ récupération du côté de Guelwaar attention avec le numéro 10 qui est en train de passer récupération du côté de Dialoré ñu koy passante un bi au niveau de l'entrejeu attention attention et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'ICA Dialoré et c'est parti euh, c'est jouer. Nous delloo en profondeur récupération par laissez Guelwaar par son capitaine de d'équipe le numéro 4 euh, croyons pas santé au niveau de l'entrejeu attention nous euh, lui pousse lui euh, pousse toujours avec laissez Guelwaar avec son numéro 11 le numéro 11 qui tente de passer arbitre bi vous décalez à gauche le numéro 5 attention à cette balle avec le numéro attention il a été ah euh. par la défense de l'ACA Dialloré. C'était bien joué de la part du capitaine de l'ICA Dialloré euh, qui a fait une belle couverture euh, sur euh, cette balle qui était dangereuse. Et c'est parti Opération du côté de Gelawar et ça s'en touche en faveur de l'AS Gelawar et c'est parti. Nous ne pouvons pas santé. Euh, Wa Diallo récupère la balle et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'ASC euh, Gelawar. Euh, donc nous sommes à la première période de cette rencontre. Euh, toujours Dialoré 0, Geloar 0, Alpha 6. Voilà, ah, merci euh, à Sénébou donc euh, toujours 0 à 0 à Cran. Ah, dans cette première période de cette, de cette finale entre l'AIC Dialoré d'Arafat et l'AIC euh, Mais pour le moment, nous vraiment pour le moment, nous un le

pour dugal donc li la loolu li la mooy bo boma bi dafa fekkoon défenseurs yi nekk guñu en place euh, défense su Jalooré moo gën a stable pour l'instant défense su euh, Guelwaar pour le moment euh, dafa dafa des stable stabilité amagul ci défense su Guelwaar il faut que seen taxawaay baax parce que Guelwaar aussi problème bi seen problème problème mu défense coach bi nee na liggéey nañ ci mais ba léegi dafa am ay failles yu bari yoo xam ne Jalooré mën na ko exploiter en Alpha Cissé. Repoussé par la défense, il me semble qu'il fort il me semble qu'à la faute, rapidement joué pour Diallo par Calné. Ah, moi, Gourgui à Solano de Calné. Ah, moi, ya, gitu. ah, ya, Papi, à Jessel balle. Pour Salut de Guélawan, qui va le remonter, qui va saisir un partenaire. Pour Calné, ah, moi, ya, ah, ah, Mohamed, pour Salut contre. La balle est maintenant sur Carnet contre Magnifique. Anna Karim qui va essayer de chercher euh, Carnet. Ah, Maya Kalabay. Et qui a faute sur euh, Kalabay grand. Ah oui. Le défenseur central, ah, le temps posé pour continuer les renovations. Ah oui, c'était bien introduit euh, par, par Karim pour, pour essayer de retrouver Caro qui était devant, qui était bien placé donc euh, qui avait vraiment fait euh, la différence face à son adversaire, le défenseur central de l'équipe euh, de, de Guéloir, donc à Footby, à défenseur de à de demaat droit au but donc xëy na le défenseur s'est sacrifié Alpha. Mohamed Diouf voilà ah, c'est Mohamed Diouf. ah il s'est sacrifié. voilà moment de def foofu si kan mooy permettre à l'équipe de Gérard ñu Koufran coup solo ah Koufran solo.

pourquoi pas ça peut être euh, la balle de OBS aussi. Même, même, même, même Pipondoy aussi, c'est un excellent ah, tireur de coup franc. Voilà. Même Pipondoy, c'est un excellent tireur de coup franc et il est présent. Donc euh, il y a un gaucher et deux droitiers. Et deux droitiers. a un ne maintenant c'est calmé ah, mooy Seydina Ndiol Ndiol Pipon euh, Pipondoy. ah oui a un ne peut-être peut-être ah, Pipondoy euh, moo koy c'est du nom. je crois que c'est Pipondoy qui va là, repousser par le mur sur le deuxième ballon. La frappe de Cédina ah, qui passe au-dessus d'avant traversant. C'était bien laissé euh, et bien parti pour euh, Seydina. Donc euh, l'équipe de Dialor est en train d'installer tranquillement dans cette moitié de terrain de, de Il faut que Guéloir gagne Gelawar bloc. Bunango Bunangoli, Gelawar Bunangoli manage ah, Il faut que vous remontez bloc. Bunkanang, Bunkanang manage C'est le ball. Et on est dans la jeu, on a perdu a repart Kanaway Khalifa. Il va essayer chercher de ah, si c'est un mauvais Khalifa ah, qui va de passer. Effectivement, même, même, même, même, même équipe conservation ballon bi jeu en tout cas pour le moment attention Alpha. Alors Jaloore qui le Bakaliba mais pas trop longtemps. La balle pour Gabriel. Voyez Gabriel. Gabriel Bidia Il va essayer de décaler pour chercher Kane dans le Diallo. Et c'est sera une chose euh, pour l'équipe de Diallo. Alpha, il faut que le gardien de but de Guéloire euh, reste concentré Alpha. Il faut qu'il reste concentré sur parce qu'il n'est pas du tout serré à le gardien de but de, de Il n'est pas encore dans son match alpha. Il n'est pas encore dans le match alors que c'est un pion essentiel là, pour l'équipe de Guelwar. Vous devez erreur. Abulé n'est pour son équipe alpha. Il faut qu'il fasse attention. pour aller Attention qui revient sur la faute. L'arbitre qui revient sur la faute. ndaxte eh, dañuy gaañ ki xam ne mooy ya, Ibrahima voilà Ibrahima qui va jouer en arrière ah, pour qui xam ne mooy El Hadji Ndiaye qui va décaler sur le côté gauche pour Ismaïla Seck Ismaïla asa dugal si ginnaaw joxaat ko xam ne ah mooy El Hadji Ndiaye il passe latéral ah, pour son capitaine qui xam ne Mamadou ya, Ndoye ah oui sur le nom de Petit ah, sur le nom de le capitaine qui va chercher qui mauvais passe récupéré par, par Gabriel Gabriel pour Albert

ah, le, ah oui, le latéral droit, c'est le grand frère de, Gabi. C'est le grand frère de Gabi qui est latéral droit, Alpha, c'est le numéro 9. C'est le numéro 9. Oui j'ai mis euh, deux dents. Le numéro 9, c'est qui c'est Gabriel, hein? Non, non, c'est le, le, grand frère de Gabriel. Ah, Gabi, c'est le numéro 4 et capitaine de cette équipe. Ah, ça va sur la, le corner, c'est Bignon. Ah, mauvais euh, renvoi. Mais je vais voir le numéro 9. Le numéro 9, ah, c'est Ibrahim amitié mon ami. je Ibrahim Tcham, mon relation que Tcham, mon ah non, El Hadji Ndiaye, voilà. El Hadji Ndiaye. Ah pour qui Ah pour calmer il avant. Il va faire une passe latérale pour calmer. Ah moi, Abdou Abdou lu muy def def na contrôle delluwaat si ginnaaw delluwaat ko sama porte calmer. Ah moi, mooy moi il change de côté. Ah jox euh, calmer mooy El Hadji Ndiaye. El Hadji pour calmer moi C'est mooy C'est Seydina. Seydina pour calmer. Ah mooy euh, Petit. Petit joxaat na ko sur le côté de calmer mooy El Qu'est-ce qu'il va Il va se qui va le trouver. Ah, le de gauche. Avec son gauche. Ah, à euh, Ah, ah, ah c'était Khalifa, l'attaquant. qui a de Ah oui, qui a permis à Khalifa. Merci, merci. Attention Khalifa qui va centrer. Repoussé par la défense. Le deuxième ballon. La frappe. Écrasé. Ah, c'est de Karim C'est de Karim. On essaie de tenter une reprise de volée, mais ça n'a pas marché. Mais quand même, c'était bien tenté Alpha. Attention Ibrahim Cham. Il va essayer de chercher par partenaire. Attention, c'est le Abdoulaye, attention. Heureusement, attention il y avait danger. Ah Alpha on nañu ne peut du match bi du match bi du match bu ça sera un match très difficile pour les deux ASC Alpha. un match très difficile pour les deux ASC. il faut qu'ils fassent attention parce que ku ci nekk ci dafa un sacré client Alpha cet après-midi. ça ne sera pas facile ni pour euh, pour ni pour Guelewar Alpha. Attention à se I'm, not sure you are. Are you going to yell Cari ni ni Jerman. Juga sesi saya urjun itu. Ramai buah kali. Ah, moi, Mamoudou Doy sur le nom de Petit. Il va aller sur le droit pour accueillir Abdou Doy. Abdou Petit. Mondial qui le met sur euh, Doy. Ah, Doy Papi. Il parle de la pour l'autre central. Alpha, c'est un match qui est très tactique, Alpha. Ah, Un match tactique, Alpha. parce que. Ah, oui. Sur le banc. Ah, oui. Sur les deux bons. Il y a de grands coachs. Ah, oui, de très, de très grands euh, coachs. Il y a Tafa Gay. à côté. ada gelar y'a Pepito akhirnya. ah oui pepito ku si nek si ñom ñaar équipe bi nga yoron l'année dernière da nga ko final en finale alors ah Pépito moo yoroon Jorgo Montagne l'année dernière mu yóbbu ko en finale malheureusement ñu gagné ko mais ki nga moy a mustapha gay a momit a l'année dernière mo yoron na a Sanche bi à yembal Alpha mais mu jëlaat fofu a 6e a professionnel a du côté de a Sanche bi de yembal donc ñaari entraîneur la yo xamné yu maga mag la motax mu nek un match très tactique Alpha Ah, moi, non, euh, ah c'est un, euh, un, milieu offensif, mais t'as pas gagné. On va revenir sur ça, la, la, la, la, passion ah, pour euh, Galawar. Bon négocié directement dans les bras de Papadiaï. Karim, mauvais passe. Galawar, c'est cette balle. Par Akane Moya, Gabriel. Bon, qu'est-ce que tu Akane Moya, Ismaëlan Alors, ah, arbitre noir. Arbitre sous le houle. Allez, Grage Rico. Akane Moya, Galawar Mélan. Par Akane Moya, Lage. Il va se dégager contre eux la luego de la Gabriel, la va la ir par de paso, la de a Mohamed, retour de position d'argent. À la retour de position d'argent par l'assistant numéro 1 rapidement par l'équipe de Galerie. par Calme Maya, Nyon, pour qui Caro, pour calmer, à ah, moyen carrément.

son partenaire Pimondo mauvaise passe ñi a xam ne ñooy waa Guelwaar mauvaise passe jàllale par El Hadj Guelwaar dans la tête par a à a Ibrahima Mbaye pour son partenaire Mohamed on est dans l'entre-champ aca xëccolo gagné par ne ñooy jàllale par Kalé mooy Sedino qui va essayer de se trouver Karambaye qui a fait un mauvais contrôle Guelwaar mauvaise passe attention c'est le bal pour Diallo

un très bon match de football, Alpha. Attention, attention, Alpha. Albert, Albert essaie de la C'était Gabi, Alpha. C'était Gabriel. Ah, Gabriel. Ah, c'est Gabriel. Un L'excellent militaire Alpha, un très bon militaire et capitaine de cet ASC, Gabriel, ancien de Wouteng de Kedougou Alpha, ancien de Wouteng de Kedougou. il a joué à pour Wouteng de Kedougou à Tifaz National, il passe Alpha 6.

Ah, balle Pas calé. moyen moment. Mauvaise passe. Elle a esquissé le La balle, Karim, de la poitrine. Pongion, il va essayer de chercher devant. Après, c'est de trouver calé. À ah, moyen, Karambay, mais la balle qui va tomber directement dans les bras d'Assad Gaï. Qui le lance sur le côté gauche. Ah, pour Etienne euh, Bidon. Etienne qui va chercher qui Son partenaire, Daoulo. Daoulo, qu'est-ce qu'il va faire Alpha, un très bon joueur, un excellent ami le terrain Alpha. Ah, il a été, ah oui, un excellent ami le terrain. Ah, lui aussi ancien de Wouteng de Kidou Alpha. Ah oui, c'est le numéro 10. Ah oui. Ah ça, mauvais passe, Abdoulaye. Contre, il y a le encore, attention cette balle. Attention Qui va le? Ah, Karim qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il de gauche Donc, euh, Khalifa. Le doublement de qui va s'entendre retrait. Repoussé par la défense. Alors, C'est le balle. La balle qui va tomber. qui joue bien Ça joue bien Alpha. Et Ah oui, ah oui. qui est en train de retrouver ses marques Alpha. Guéloir qui est en train de retrouver ses marques dans cette rencontre. Donc attention à l'équipe de, de Dialoré parce qu'ils ont un sacré client cet après-midi Alpha. Voilà, c'est cette balle. Pour Dialoré qui arrive. Ah, pour Dialoré. Ah, Moïse Melo. Pour Khalifa. Il avait dit Monsieur Chindevi. Bon, puis Melo, joué. Khalifa. Khalifa, qu'est-ce qu'il va faire Il va provoquer. On l'a fait centrer. Il va centrer. La tête de la défense. Donc, sur le deuxième ballon. Et à Stafford. Alpha eh, il faut que il faut que les militaires de terrain de Diallo parce que xam nga Karo ak euh, ak Khalifa rek ñoo nek ci kaw 4-4-2 la ñuy joué. le deuxième ballon. voilà deuxième 4-4-2 boo koy joué bu Khalifa bu ben benn bu ben attaquant bi démarqué décalé ci ben côté bi il faut mo am ay militaires yu ko gunge. xam nga dama il faut mo am ay non. xam nga xam nga xam nga bu fekkente ne bu. Euh, jaloore jaloore jaloore ñaari attaquant la ñam Seynabou Seynabou jaloore ñaari attaquant la ñam il faut que seen milieu terrain di gunge maanaam di bokk ci contre attaque yi sinon buñ ko deful boo amee benn attaquant bu décalé ci benn côté récupérer bal bi foofu. ci ci ci ah, défense adverse manam ci surface de réparation adverse ben ben attaquant rek mo fay nek té day wéet té buñu ñu pour ñu duggal fa bi da fay xawa da fay xawa jafé motax il faut que il faut que à ah, les militaires de terrain de Jalooré ñu gunge contre attaquer pour mëna a créer surnombre sur la défense adverse pour mën ci dugal but muy ah, ki nga xamné moy Khalifa ak Karo dañ fa xawa a il faut que militaires yi di si gunge muy Pipo Ndoy ak ñi mo andal ci militaire bi il faut que ñu gungé contre attaquer yi buy créer surnombre ci défense adverse pour mëna duggal ball mais mais Gelwaar mu ngi ñëwaat ci match bi bu baaxa a baax

jàkkaarloog euh, monument Pape Bouba Diop am nañ bu nek marché central euh, burufisk euh, ci mbedd mi jëm marché Ginaar jàkkaarloo ak li nga xamantene moy centre commercial Demba Labay Ba te ñu ko centre commercial Rasoul donc mo jàkkaarloo mom nek ci angle bi ku fa dem vraiment bo soxla si ravitaillement di kam ba paré seen bu li ci gëna a neex moy dañuy def livraison à domicile aussi. Ah, Waouh, et c'est parti. La balle est maintenant en possession avec l'AIC Guéloire. Un ballon avec euh, l'ICA Guéloire. Et c'est parti. Euh, dégagement au niveau du rond central. Récupération du côté euh, de Dialoré. Attention, et la balle sort en touche en faveur de l'ICA Guéloire. Benen partenaire baangi non. muy Mbay Business, qui le président de l'ICA Dialoré. Bay Fama, le jeune président. Bay Fama c'est parti. Euh, la balle est en position avec euh, l'ICA Gelawar et c'est parti. Euh, Moudega la ballon repoussé et ça sort en touche en faveur de l'ICA Geloar, toujours avec le numéro 5. Un touche pour Dialoré. c'est parti. Attention. derrière. Attention. Et la balle a été repoussée euh, par le gardien de but euh, de l'ICA euh, Dialoré au niveau du rond central. récupération du côté de Dialoré. Et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'ICA Guéloir. Faute pour Guéloir. Et c'est parti ñu a passé un au niveau de l'entre-jeu. Ils sont en train de pousser Ballon euh, ballon repoussé euh, par la défense de l'AIC euh, Guéloir. Récupération toujours du côté de Dialoré. Attention, Guéloir récupère la balle. L'arbitre siffle une faute en faveur de l'AIC Dialoré sur le numéro 75 Abdoundoy. Faute sur Abdoundoy. Ah, Abdoundoy, l'excellent L'excellent latéral à droit de cette équipe euh, de Dialoré, ancien euh, attaquant aussi Abdou. Euh, le fils de Kael Ndoye, ancien défenseur central. Mais Abdou, Abdou tu première période. Et c'est parti. touche pour l'ASCA Guéloir et c'est parti. Moudurko, le capitaine, le numéro 4. Il fait la passe. Touche touche pour maintenant Délo maintenant. à Chiginawa. ci le défenseur central Moudef. dégagement en profondeur récupération de balle du côté de Geloire avec son numéro 8 y ngi passante de balle à récupéré attention à cette balle nous ko à ginnaaw mu relancé ko bal repoussé par la défense de l'ASC à waa Jalooré à nañ la possession de balle ballon toujours avec dialoré attention euh, Moudef au euh, centre la ah, balle repoussée ah, par la défense de l'AIC Gelowar. Wadialore récupère la balle. L'arbitre laisse l'avantage. On décalé à droite, Diorko Abdou. Ah, ballon toujours avec Abdou. Et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'AIC Dialore sur Abdou La faute sur Abdou. La faute sur Abdou. faute euh, sur Abdoundoy. Donc actuellement, euh, nous sommes toujours à la première euh, période, 41 minutes de jeu. toujours euh, 0, euh, 0 et c'est parti, on va regarder ce coup franc euh, sur ce centre. Attention directement euh, dans les bras du gardien de, euh, de à Guéloir. donc nous sommes à la 42e minute de jeu. toujours Guéloir 0, Dialloré 0, Alpha 6. merci encore faute. Ah, le quatrième arbitre de à nous montre 4 minutes de temps Alors Ali euh, euh, de la première période il que 4 minutes de temps avant la fin de cette euh, première période effectivement 0 0. Ah 0 à 0 match très serré Alpha. Un match très difficile pour les deux Ah, ah un match très technique aussi. Tactiquement aussi vraiment à présent parce que à ci mayul adversaire lu de bari Attention, va sur le coupon. Et c'est Etienne euh, qui va son partenaire. Euh, qui a Etienne qui va La balle est dans la soirée Et que Diallo par euh, Pour son partenaire. Il que c'est Pour Karim qui va laisser le souhait à Karim Karim Diop qui revient en arrière pour pour qui Pour là, qui arrive en position de la euh, gauche. Il y a été signal, on y a un Kanamay à Pipanoy. Agnon Pipanoy. Il va chercher devant pour essayer de trouver Caramay. Euh, la défense de euh, la grande de pour Etienne, pour Salut Sujet contre et qu'il y a ah, faute. Il y a faute signalée par euh, l'excellent arbitre Gablé, Amaya ah, euh, Mohamed Tobakranja. Alpha, xam nga xam nga lu xaw a gêné tuuti euh, équipe Diallo rek mooy milieu terrain milieu terrain bu Guelwaar bi ni ñu taxawee dafa baax pourtant 4 000 terrain Diallo rek contre 3 000 terrain bu Gelawar. mais boo seetloo à chaque fois bu dee côté droite là, attaquant Gelawar, Guelwaar bi ne foofu day dugg ci biir terrain bi gonflé gonflé ko assez d'espace euh, équipe bu Jalooré bi du ko mën am alpha 6 donc bu Jalooré bëggee insister ci ressortir ballon bi proprement rek mën nañ ko intercepter à chaque fois wala ça nous ñu ko tous euh, milieu terrain yi jël ko contre leen te bu boobaa mën na ne danger il faut qu'il fasse attention alpha il faut qu'il fasse attention comme tu l'as si dit il y a Thiam pour la touche c'est repéré par qui que c'est Albert qui le sort ah, C'est tous de l'autre côté de la tribune des Gouvernes Albert Lagnon, c'est le grand frère de Moi Magou. Moi Magou qui est euh, amené. Ah, moi, Magou euh, Gabriel. Gabriel. Ah, ah moi, Magou euh, qui aussi. moi, Etienne. Donc, il y en a trois ah, dans cette équipe de Guélévar. Ah, moi, Albert, Gabriel, ah, qui a nommé Etienne Effectivement, attention le Selbal pour hein. Salut Cissé le ñu Cissé qui dépasse le rond central vous ngi dugg seen téere bi Karim ah, pour calmer mooy Pipo qui dégage sur le côté droit ah, pour calmer ah, mooy son partenaire euh, qui va centrer ah voilà Karim oh, souvent c'était bien joué voilà qui a centré ah c'était bien introduit euh, par par Pipo l'excellent milieu de terrain corner sortant une tête de Dalo sur le deuxième ballon Ndiol c'est du il va remettre en profondeur. Repoussé par la défense, euh, par le milieu défensif calais. Ah, ah a Gabriel. Ah, ils sont solides, Alpha. Ah, ils sont solides et très bien concentrés et disciplinés aussi tactiquement, l'équipe de Guéloir. Ah, c'est sujet également. Là-bas, il dans l'entrée, dans, dans, dans, Et que c'est une force. Allez, ah, faute calmée. Moi, Ibrahima qui a fait la faute. Rapidement joué par l'équipe de Galabar. Calmé. Ah, moi, Albert. Ballon perdu. le Diola Loco. Donc, calmé. Moi, Ibrahima. Moudou Joko en business. Mais le retour de Pibonoy dégage ballon. Balba Isikao. Inter de Mohamed. Pibonoy qui se dégage. ça, calmé. Ah, moi, Ibrahima. Pour calmer moi, Abdou Abdou, qu'est-ce qu'il va faire Abdou qui revient en arrière pour son capitaine. Ah, Bogoul Sani. Bogoul Sani. Moi, Pibonoy. Bogoul Sani. Ibrahima et que sur cette passe ah, c'est l'excellent arbitre euh, Mohamed Tabakran ah, di soulever li la fin de cette première période ah oui euh, vraiment la euh, première période bu bu bu Alpha vous mettez métti signal ñaari équipe en tout cas espace bi Barry trop donc Jalooré amoon mon opportunité quand même ce début de la première période bi a eu opportunité am ñaari occasion nette. yo xamné ne mënoon malheureusement pour nous. Ah, à ko ils sont ils n'ont pas été efficaces ah, de même que à ah, Guelwaar aussi def na réaction immédiate à répondre à Dialoré Moi, it une occasion nette de la part de l'attaquant très puissant de cette équipe de de donc oui, Etienne nga xamné ne de mais malheureusement pour moi, à ko donc mu nekk match boo xam ne ah, tactiquement ah, ni équipe bi taxawee ku ci nekk da nga gêné sa morom moo tax match bi premier mi-temps bi métti mais am naa yaakaar ne Alpha en deuxième période bu benn équipe dugalee match bi dina gën a ibbeeku parce que c'est deux équipes ah, joueuses yoo xam ne am nañu am nañu am nañu ay ay joueurs de talent am nañu ay joueurs de qualité vraiment am nañu ay joueurs yu mën a def à différence mais li nga li seereel match bi mooy final la aussi te final dafa xaw a diis Alpha. boo xoolee li nga xam ne mooy wàllu saint a ah, c'est du 50-50 ah, Suwalu possession ah, Suwalu possession bi donc c'est du a 50 Suwalu tir cadré Suwalu tir a nga xam ne ñooy Jalooré def nañu 8 tir ñi di Guelewar def 2 tir Suwalu tir cadré ñi nga xam ne ñooy Jalooré def nañu benn tir cadré Gallo Wade dama ko la 28 à 4 si walu corner yaakaar naa ne égalité la un but partout ku nekk am nga benn corner si walu hors jeu ki ànd mooy Gallo Wade dama ko la benn hors jeu ñu di waajal amaguñu benn hors jeu et que si walu faute yaakaar naa ne Jaloné def na 10 faute Gallo Wade def 7 faute si walu carton pour le moment Gallo Wade ñoom benn carton jaune a amagul ni en jaune ni en rouge yaakaar naa match bi dans cette première période bah, C'est un match euh, très équilibré, Alpha. Et notre première période euh, très équilibrée entre les deux ASC, à celle de Dialore et de Gelawar. Mu nekk ñaari ASC yoo xam aussi xamoon nañ ne euh, ku nekk ci ñoom ñaar xamoon na ne match bi du yomb si yow match bi du yomb si yow match bi tant amul but du ubbeeku à 100 donc donte Dialore am na ñaari opportunité ba raté ko Gelawar une opportunité dugalu mais ñoom ñaar. lu ci way may sa morom sa adversaire da ngay jël té cédé parce que ay adversaire du redoutable la ñoo xamné xamna né ku ci bo may tul sa morom pour mu dugalaat da fay xawa jafé mais amna naa yaakaar ne bu ñu dugalee benn but rek match bi mën na bi bii mën na bari mën na am spectacle mais tant que kenn dugalul match bi day continuer serré parce que ah, tactiquement ah, ni ñaari équipe bi taxaw dafa baax Alpha voilà merci merci à euh, mon consultant maison Mbaye Fama c'est le, le, le, le jeune président de Dialoré moo ñu accompagné ci match bi euh, te yor koñ kenkaayri fii ci biti donc accompagné woon nañu euh, ci match jaloore yële passé bii aussi mu defaat ko donc euh, mooy yor kenkaayri bi boo génnee ci stade bi rond point stade bi rek à droite am na beneen showroom boo xam ne karo rek lay jaay donc kon képp ku bëgg a karo wala nga bëgg a ci mbay faama ngay dem am nañu beneen partenaire boo xam ne moom it waa waa waa waa Arafat la moom moom it mooy borom 3SB euh, nga xam ne a sant Serigne Saliou a business a mu yor ñaari magasin di def alimentation générale benn bi mu ngi marché central bu Tëngéej ci mbedd mi nga xam ne moo jëm marché à ci jàkkaarloog centre commercial bu Demba Labay Ba nga xam ne moom la ñu léegi centre commercial Rasoul en face ba pare dañuy def livraison a domicile loo bëggee ci ravitaillement mën nañ la ko jox boo bëggee ñu livrer la ko à donc mu ngi foofu ci marché Tëngéej marché central bu Rufis am beneen

jug fecc parce que gis naa fi ay magu démb mag ñi nag li leen di feccal xam naa ko

perdu. Mais en tout cas, dans cette première période, dans cette kita période, ñaari kii ku am na occasion net pour dugal li nga xam premier but ah, oh, ah, ah, Di nah, Mama Sadi, Mama sari l'ancien capitaine ada la SC Cité Millionnaire. Cette année, mu sol les couleurs de la SC Cameroun.

ah 10 aussi vraiment ah, nos téléspectateurs ah, ah, depuis le de cette finale vraiment ñu ce moment l'arbitre central l'excellent Mohamed va donner le coup la seconde c'est fait pour l'équipe de la Ah oui, qui va être euh, peut-être décisif Alpha, qui va être peut-être décisif pour. Euh, euh, pour les deux pour que vraiment nous décanter situation pour que nous mettons le but

Ismaila, la déviation de Khalifa. Acha Gabriel, pour son parler qui va se dégager. Ah, C'était calmé moyen. Ibrahim Ndiaye, la balle qui sort en touche. Et c'est pour l'équipe de Dialoré. Et qui a mooy le numéro 9 di Ibrahima le Kros est blessé alors Moi, action tout à l'heure à moyen mooy à la défense la dans la qui fait cherche attention Salut, c'est encore d'accord c'est ce qui va essayer de servir Albert mais la couverture de la ah, ah non, non, non, Abdou, Abdou il n'est pas à 100% Alpha. Ah, Abdou, Ndoye, il n'est pas à 100% ah, parce ah, qu'il s'est blessé. Il a une blessure qui, euh, qui genou avant le match. C'est ce qui a porté préjudice à l'équipe de Dialoré avec Abdou. Parce que Abdou, joueur le Sawar, mais c'est le premier mi-temps. Donc, il le premier mi-temps parce que genou, il est à 100%. Attention. Dans la soirée, il n'y a l'arbitre. Arbitre de la Khaoul. Arbitre de la Khaoul. Agent Khalifa. contre D'abord qui réussi à calmer. À moyen Etienne. Ah, un retour de position oui, d'Orjo. Signalé par. Mais c'était encore euh, chaud, Alpha. Ah, du côté de ah oui, c'était encore chaud du côté de Dialoré. Il faut que, il faut qu'il euh, reste à, à concentré derrière. Il faut qu'il reste très sûr et concentré derrière parce que euh, les les attaquants de de Guelwaar mën nañu def différence Alpha mën nañu def différence bu ñu opportunité donc il faut qu'il euh, avec la défense de de de de il faut qu'il fasse attention. aca selbal pour ñaani ñooy waa Guelwaar par kenn mooy Etienne et que y a fort sur lui il y a faute sur lui a euh, signalé. L'arbitre central, le calme cran. Moya Mohamed. tient, c'est le ball. Pour contre-manque de à Tchadou, pour son partenaire qui va se dégager. C'était euh, petit le Ball avec euh, Nyanoui. Euh, Diallo, Khalifa. Khalifa dans l'Elenco. Récupéré par Kane. Moïse Cham. Qui va changer de côté euh, pour essayer de trouver un partenaire. Est-ce qu'il va le trouver Kanamaya ah, salut Salut contre par Abdoundoy. Ouais, salut de Faydial salut Saliou, Delaware le signal. Djok Kanamaya, Etienne Bignard, Etienne Kalédion.

parce que le numéro 1 voilà, mi Ibrahima Thiam. Ibrahima c'est le latéral gauche. donc c'est le numéro yi. dañu jum numéro yi. kon le latéral gauche. voilà c'est le c'est le frère à Gabi. Gabi donc le numéro yi. moom ak l'attaquant numéro 17. Albert Albert ñoom ñooy euh, ñoom ñooy frère Gabi. Acha Ibrahima attention. qui joue dans l'entrejeu. pour son partenaire Kelle. ah mooy petit. amul information amul woon information. il va décaler Abdou Ndoye contrôle manqué il est dans l'arrière, qui en envoyé à Piboundoy, qui dégage pour Abdounoy, en position de milieu centré. Abdounoy, Abdounoy, qu'est-ce qu'il va faire Abdou il va centrer, mais directement dans les blancs. Allez, Kamlé, à moyen Arnaud qui relance pour son milieu défensif, Kamlé, à moyen Gabriel, Gabriel, excusez-moi. Acha Kamlé, moyen Cédina Lyon, Cédina pour qui Pour Karim dia qui va décaler à pouvoir calmer et Khalifa dans le doublement de calmer moi son partenaire Khalifa Tébalabi, il faut failli centré dans la surface réparation mais c'est facile directement dans les bras il faut que nous y ànd moi il est mort tout à l'heure il faut que il faut que les les de de de chez plonger ci Alpha il faut que nous plonger di l'espace nous intervalle yi sinon bu ñu créewul surnombre foofu être difficile trop pour nous doubler bi Alpha. Euh, difficile. il faut que y plonger di di utiliser l'espace il nañu jël espace yi plonger ci. acca Etienne euh, Balbia General iliyotusha, acha kyana maya dauda, acha sene bu mobile nga doxal ana tan na sene bu di defaraat ah, li nga xam ne mooy li di bagage écran yaakaar naa ne ah, ni ñu entamé li nga xam ne mooy la première période écran yaakaar naa ne aussi ah, ñaari kii bi noonu la ñu ñëwaatee encore si li nga xam ne mooy la deuxième période mais pour le moment écran ah match bi amagul ah, ah, bu difficile la. match bi du mën a du yomb xam nga xam nga xam nga Jalooré mënul dominer ah, Guelwaar largement mënul nekk parce que Guelwaar équipe bu mag la équipe bu baax la am na ay joueurs de qualité am un très bon ba pare jàngat jàngat bu baax a baax. donc Jalooré aussi Guelwaar li mu doon def yeneen équipe yi pour mu def ko Jalooré day difficile parce que Jalooré équipe bu mag la te it entraîneur u Jalooré a na Guelwaar bu baax a baax ku ci nekk da liggéey lu baree bari préparer final bi pour que nga bañ ko may nga bañ ko def pour que sa adversaire a exploité ko motax ñom ñaari ñam motax mu nek match bo xam match bu difficile la bu difficile la difficile. acca kenn may les attaquants de Ibrahima cha tu va jouer de bon après ah, essayer de trouver euh, Daouda mais la couverture de euh, Petit alors da koy protégé ah, bal bi euh, gën a amené moy leader tout ça ah oui c'est Abdoulaye qui va le jouer à ah oui il était présent le capitaine et défenseur central de cette équipe de de Dialoré à Petit Ndoy, le, fils euh, de Kayan Ndoy, le jeune frère Abdou Petit Ndoy. le 52e dans cette rencontre, Galerie 0, Galerie 0. Au oh, Alpha 6, Diadiof, euh, euh, donc euh, nous sommes à la 56e minute de jeu. toujours 0 but partout entre les deux équipes. ici parti avec l'AIC Dialloré qui fait une passe en profondeur. Attention, récupération du côté de Dialloré, toujours. C'est maintenant avec le numéro 60. Attention, il tente de passer. Attention à cette balle. Attention et directement dans les bras du gardien de but de bien tenté hein, de la part de Halifa. Mais malheureusement, ça atterrit entre les, euh, dans les bras du gardien. Euh, Dialoré toujours euh, qui a la possession de balle au niveau de l'entrejeu. Attention, nous Delo nous en profondeur. Attention, attention à cette balle. Attention à cette balle, nous et l'arbitre siffle une faute en faveur de à Guilloire faute euh, pour euh, Guéloir. Euh, le gardien, le joueur du Moisse. Et c'est toujours le gardien de but. session avec euh, Loïc guillois euh, sur euh, ce coup franc. C'est parti. Mou décalé à gauche. Donc l'autre défenseur central. La passe, attention, récupération du côté de Dialoré et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'AIC Guillouard les le sifflet. touche pour Gelawar, ballon toujours en position avec l'ICA Gelawar toujours qui ont de passer. Ils de passer et euh, récupération du côté de Et L'arbitre siffle une faute en faveur de l'ICA Guilloire toujours et toujours le numéro 5 euh, qui va jouer la faute en faveur de son équipe Ibrahim Kiam c'est parti. Euh, récupération du côté euh, de Dialoré euh, par le gardien. ñu ngay passante la balle waa Guelwaar récupérer une balle bi par son capitaine mu jox le numéro 10 qui est donc dépassé Daouda Dauda, Dello, balle bi ci ginnaaw jox ko Demba quoi euh, attention. Récupération du côté euh, de Dialoré, attention, et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'AIC euh, Dialoré. Euh, pour Dialloré. On dégage Balbi en profondeur. Attention. Attention à cette balle. Et l'arbitre euh, Nina et Il dit qu'il n'y a rien. Il siffle un corner. En faveur de l'AICA dialoré corner pour Dialoré et c'est parti. Attention euh, sur ce centre, deuxième poteau et la balle a été repoussée euh, par la défense de l'ICA Guelawar. Récupération toujours euh, du côté de Dialoré. Mon relancer Balbi et l'assistant numéro 2 signal orge jeu Signal Et la balle est maintenant en possession avec l'ICA Guelawar nous Sibalbi récupération du côté de Dialoré euh, Mungia a euh, des une passe euh, au niveau des intervalles et la balle a été interceptée waa récupère la balle avec maintenant le numéro 5 et l'arbitre siffle une faute sur le numéro 5 de l'AC Guelwaar Ibrahim Thiam euh, il joue la, euh, faute, euh, mu le numéro 11 mu fait une passe en profondeur et il n'y avait personne. La balle atterrit directement dans les bras du gardien de but de Dialoré, Ibrahima Niabali. nous dégagez la balle en profondeur. Ballon repoussé par Ibrahim Baïa au niveau du rond central. Récupération du côté euh, de Dialoré. Nous relançons pour attention. Nous pouvons passer au niveau euh, de l'entre-jeu. Récupération du côté euh, de Guéloire. C'était bien joué de la part de ce joueur. Attention, attention à cette balle. Attention à cette balle. toujours avec Guéloire. Il tente de passer le numéro et euh, l'assistant numéro 1 signale 1 hors-jeu. Hors-jeu. La balle est maintenant en possession avec euh, l'ASC euh, Dialoré. Et c'est parti. santé euh, c'est maintenant avec euh, le numéro 55 euh, et l'âge mu modèle global bi ci ginnaaw jox ko Mamadou Ndoye nous relançons bal balbi attention attention à cette balle avec l'âge, l'âge qui tente de récupérer la balle et la balle a été repoussée hein, par la défense de l'ASC Guilloire maintenant avec euh, l'équipe euh, de Dialoré. Et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'ASC euh, Guélois. ballon en position avec euh, l'AIC euh, Guéloir euh, sur cette balle, ce coup franc. Et c'est parti, Moudega Moussantreko, la balle a été repoussée par la défense de l'AIC Dialoré. Attention sur ce contre, Moudekale à droite, Durko, le numéro 50. C'est parti, pas santé, attention arbitre bi nee na dara amul ñu relancer ko euh, waa et la balle a été repoussée euh, par la défense de l'ICA Dialoré et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'ICA Dialoré euh, actuellement à Kondiaï, il y a un match bi dafa ralentir waaw xam nga xam nga match bu metti la match bu metti la loo xam ne xamoon nañ ne lay demee final bi parce que final xam nga dafa xawa a pourtant ñaari équipe yu yu man yu am yu mën joué lañ am nañ am nañ bu baax mais euh, tactique bi ñaari entraîneurs yi di tey moo xaw a gêné euh, partenaires yi euh, donc moo xaw a gêné adversaires yi autant pour moi moo tax mu nekk match boo xam ne vraiment match bu métti la ci ñaari ASC te xaaroon nañ ko ah xaaroon nañ ko match mënul mënul yomb donc situation bi moom xam naa ne pour mu décanter du yomb seen bu pour mu décanter wu du yomb. Euh, donc euh, match bi euh, dafa xawa Metti des deux côtés mais chacun est en train de pousser malgré que deuxième mi-temps bi ku si parce que l'équipe ku si erreur. très bon attaquant Seynabou un excellent attaquant le numéro 17 et attaquant axial de cette équipe de de c'est parti la balle est maintenant en possession de l'IC Geloire avec euh, le numéro 9, Etienne euh, Bindia. Euh, récupération du côté de Guéloire et l'assistant numéro 1 signale une faute en faveur de l'AIC Dialloré. Faute pour Dialloré. Et c'est parti Attention, euh, oh, la balle a été perdue. C'est maintenant en position avec l'équipe de Geloire. Attention à cette balle, le numéro 17 euh, qui fait la passe. Et euh, signalé euh, par l'assistant numéro 1. Mais c'était bien joué à Sénabou. C'était bien, joué. D'abord le numéro 17. C'était bien joué. Albert Bidjar qui a fait une passe au numéro 13, mais malheureusement, il était en position de jeu. Mais c'était bien joué quand même, c'était bien joué. Donc il y a un changement qui se prépare du côté euh, de Guéloir. Euh, donc euh, le numéro 12 va faire son entrée. C'est un Insa Bruno Diata. ça va faire son entrée. Il prend la place de Saliwa 6. C'est Insa et ça, Bruno Diata qui prend la place de Salou Cissé. Euh, donc euh, la balle est maintenant en position avec euh, l'AIC Dialoré. Euh, le gardien décalé à droite euh, le défenseur central mu de une passe au niveau du rond central récupération toujours du côté de Dialoré attention pas santé passante euh, arbitre de pas avantage et il laisse l'avantage. Récupération toujours du côté Dialoré. Attention à cette balle. pour le une passe au niveau des intervalles. C'est maintenant avec Khalifa. Ballon avec Khalifa qui train de passer. Khalifa qui tente de retirer. Et la balle a été repoussée par la défense de l'ASCA Guéloir. Et l'arbitre siffle une faute en faveur de l'ASCA Guéloir. Faute pour Guéloir avec le numéro 8. Léa Radiant Ibrahima. La balle avec Ibrahima qui va tenter un dégagement en profondeur cherche le numéro 10. Et la balle a été repoussée euh, par la défense de l'ASC euh, Dialoré. Euh, Moudekale à gauche. Attention, il cherche Khalifa. Et la balle a été interceptée par le capitaine de l'ASC Gelowar et l'arbitre. C'est Philippe faute en faveur de l'ASC Gelowar. faute pour Guéloir. des deux côtés, chacun est en train de pousser. Euh, donc nous remercions à nos partenaires qui nous euh, accompagnent euh, ce soir sur la grande finale qui oppose Geloire à Dialoré, Mouy 3SB Sainte-Sorigne saliwa Business depuis le marché central depuis les HLM en face du monument Papa Bouba Diop alimentation générale lay avec le président Abdoulaye Seer euh, Jalloré muy euh, Mbaye business euh, donc di leen jaajëfal di leen remercier voilà Mbaye business pour am boo xam ne quincaillerie lay jaay donc neuf filles ci rond point HLM

lepp loo bëgg ci karo mar ak bu karo bu mën a ne boo fa demee incha allah di nga ko am ak mbay euh, mbay euh, business nga xam ne mooy euh, mbay Fama di président bu Aïssé Dialoré ak aussi vraiment Pape Pape Sène Pape sen nag mooy commerçant bu mag bi moom moom vraiment moo yor alimentation générale lépp luy ravitaillement boo ko soxlaa boo demee ci Pape sen marché central bu Tëngéej wala en face à monument Pape Bouba Diop rek di nga ko am seen merci à 3SB merci à Mbaye Business parti euh, euh, euh, sur cette rencontre. Attention, la balle est maintenant en position avec l'AIC la Ballon repoussée par la défense de l'AIC Dialoré. Nous relançons Balbi au niveau du rond central. Wa Dialoré nous pousse. Et la balle a été repoussée niveau du rond central récupère la balle Wa Jalooré euh, ko senay loxo euh, euh, ça sort en touche en faveur de l'ASC Geloar. donc nous sommes à la deuxième période de cette rencontre toujours zéro par partout entre les deux équipes Alpha 6 voilà merci vous À Kokande. Ah, moi euh, Khalifa, il est dans l'entrejambe. Kokande moya Pibanda, qui décale pour après euh, Karim. Ah, Karim, c'est euh, cette balle. Karim, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'entrer. Il à la super Sortez Le danger est toujours là. La frappe de Khalifa. Ah, oui. Le deuxième ballon de Khalifa. Ah, qui passe au-dessus de la main traversante. C'était pas cadré, mais c'était bien joué quand même. C'était bien joué d'abord à de la part de Pipondoy qui décale pour retrouver ah, Karim euh, qui était euh, à, à seul à droite. Et Karim a fait la différence face à son adversaire. Après redresser a euh, passe à sur de réparation pour retrouver à qui était très bien placé. Ah, malheureusement pour Caro, à télescopage avec le gardien de but à de, à Balbi, à deuxième ballon Bignou, à Tchè Khalifa, Khalifa à en à Tankam de du pied. Malheureusement pour Khalifa, c'était pas cadré, mais Alpha c'était bien joué hein, de la part de cette équipe euh, de Dialoré quand même. Voilà, c'était bien joué de la part de ah, moi, Khalifa sur le deuxième ballon. Et que c'est à qui à calmé. Ah, moi, le potier de Galava à Arana Gaï s'est blessé. Il a canonné à Niam Dakra tout à l'heure. Galava, c'est le premier changement. Avec euh, la sortie euh, d'Ikane Moya, euh, salut, salut Cissé, qui a laissé sa place à Kamne. Ah, moi, un sang d'Akra. Oui, le premier changement du côté de Galava de Mais du côté de Diallo pour le moment, d'abord, vous waaw defaguñu changement et pourtant à euh, 4-4-4-2 la ñuy joué deuxième mi-temps bi gis naa ne euh, Jalooré mu ngi retrouver ses marques un petit peu mu ngi ñëwaat ndànk-ndànk parce que euh, ñi nga xamante ne ñooy milieu de terrain Jalooré milieu de terrain Jaro bi ñu ngi ñu ngi retrouver seen marques ndànk-ndànk di ñëwaat donc li des rek mooy xëy na ñu accompagner ñaar ñi si kaw muy Khalifa ak Karo Mbaye Alpha. voilà donc merci. aca gelar, sisal bal pakalni amoyla numéro 14 Demba Diop qui le reçoit son partenaire Kalmim Albert qui fait cette balle aca Diallo Khalifa kita déballe à Limigane Khalifa conqué par ah, kami. amoya ah, Gabriel poussons le terrain droit Etienne et bi métti na Alpha waaye c'est normal la ah, bi métti na parce que bataille bi ni am ci milieu terrain bi jéggi na dayoo c'est-à-dire match la boo xam ne am naa yaakaar ne ah, agressivité bi ci am ak présence ci deuxième ballon présence ci njëkk a ak sa rek ku ci teggi boo méttiwul Alpha dinañ la gagner parce que bu méttee méttee métti aca Ibrahima Mbaye le euh, Guelwaar sur ce coup franc la tête d'Albert directement dans les bras de Ibrahima Il va dégager avec pied gauche. Mauvais dégagement, récupéré par la Ah, moyen, latéral gauche, calé. moyen. Cam qui perd cette balle. Ah, à Ah, Dialoré par euh, Karim. Kideka pour qui Pour son partenaire Elage, Kideka sur le côté gauche. a ah, pour calmer, Moïse le derrière gauche, Ismaël Essay. Ismaël qui va essayer de cesser Calo. Euh, euh, mais la balle qui va directement dans les bras. En dehors, il mal négocié. En dehors, pas de l'équipe de Dialoré. Dernière passe, mais moi, de Dialoré. Parce que euh, Dialoré, il m'a retrouvé ses marques en deuxième période, joué ou non. Donc, entente, bi, solidarité, bi, avec vraiment collectif, bi, vous Dialoré, il commence à dire que nous avons un efficace bi ak efficacité bi devant les bi lol mo dess ba pare militaire yi aussi moy li mo wax di gungé euh, attaquant yi di len pour ñu créer surnom ci ci défense adverse parce que jalo euh, rek dañu wéet ci kaw ndax Karo rek mo fa ne ak Khalifa voilà ah Gelawar Alpha may nuyu sama ben jigen bu ñuy wax Jaynaba Jaynaba donc euh, depuis depuis Arafat xamna né mu ñuy sétane ci Galaxy TV Sénégal di ko nuyu di nuyu aussi wa këram waa yep yëpp yep këram ñu leen di ñu leen di nuyu vraiment euh, ay doomam ñu ngi seetaan di si di nuyu aussi maire euh, Ndeye Wali Thiam ñoom Rokhaya Ba ñoom euh, ñoom Aïda Diallo ñoom Ndeye Cheikh Ndiaye ak sama dom nga xam ne mooy Pambay bu bu bu Ndeye Cheikh xam ne mom vraiment euh, ñewul ñewul ci stade bi xaritam mo ñew mais ñukay ñukay ñukay ñukay ñukay ñukay ñu nuyu bu baaxa a baax a di nuyu wa Arafat yeb Alpha Cissé bàyyiwuñu kenn aca ñu xal sonu ay allez mané dama am sama benn doom bu ñuy wax papa mbay way papa mbay xaritu mohammed la donc moom ñëwul quoi mu ngi seetaan bi depuis arafat di dom si ndey cheikh ndiaye papa mbay ñu koy nuyu di nuyu yaayam ndey cheikh ndiaye aussi di nuyu aussi ñaari sërëm yi mu am ay euh, ayta sous ñu koy nuyu bu baax momit nga xam bu ñu ayta sous dina xam moy moy moy ku ndaw ki ñu koy nuyu momit bu baaxa baaxa baax ñom ñep depuis Arafat Alpha. voilà Ablaye ya euh, Guidé euh, depuis euh, merci voilà merci Ablaye merci beaucoup yaakaar naa ne moy serina Seydina Ndiol yaakaar naa maintenant kenn mooy l'entraîneur Tafa. def na bi parce que boo dafa hein. peut être euh, un attaquant ah, muy le ak changement tactique la c'est un changement tactique. parce que 4-4-2 le démarrer match donc 4-4-2 bi dugalu ci en première période en deuxième mi-temps mu ngi retrouver ses marques équipe baa ngi retrouver où ñu ngi commencé jouer mais li des à euh, créer surnombre ci kanam dafa gis ci kanam dafa wéet xëy na li ñuy wax lolu la tafaa gis que ci kanam dafa wéet ñaari attaquant rek ñoo fa pour ñu def différence day yom moo tax mu wàññi milieu terrain bi yok attaque bi pour que vraiment ah, bu milieu terrain yi am ñetti possibilité ba ñent pour que vraiment ñu mën créer surnom ci défense su ah, gelawat pour mën a ah, jéem a bi Alpha Cissé Akara euh, l'excellent libéro ala Guelwaar euh, le numéro 15 euh, Momar Diouf un gros mot de le parce qu'il va sortir sur blessure. Voilà, il sera remplacé par le numéro 18. parce que bon, on a couverture du Solo du côté de Guelwaar. Maintenant, il est sorti sur sa blessure. Effectivement, c'est un, un, défenseur euh, qui est très intéressant euh, si c'est équipe euh, Gelowarbi. Donc, Hamnane, Bougene, il a manqué, il a manqué Gelowar, Loubaré, Baré, Baré, Alpha 6. Après, Dialoré, attention dans la séparation. C'était Khalifa, mais directement dans les bras. Ah, mais c'était bien joué quand même. C'était bien joué aca inta de Ismaila bal baa ngi si kaw si rond central bi Comme moo koy récupéré xëccoo Et inta inta calme mooy Ibrahima Albert décalé ko quel joueur de Gabriel quel joueur Gabriel Ah, jox ko calme mooy Ibrahima Ibrahima fàtte na bal bi ndaxte ñi nga xam ne ñooy waa jël nañ ko joué ko pour jox ko calme ah mooy le nouvel entrant ah, sol euh, Mohamed qui va centrer le centre de Mohamed a été contré pour son premier ballon qui nga xam ne remplacé tout à l'heure ah moo remplacé kenn mooy Seydina Ndione ak non. waaw xam nga xam nga euh, Seydina vraiment euh, c'est un milieu de terrain qui est qui est qui est, qui est en gaucher euh, qui est qui est très bon un très bon milieu de terrain mais Tafa Gueye dafa dafa juger nécessaire wañi milieu de terrain bi attaque bi moo tax mu génne ko dindi 4-4-2 bi indi 4-3-3 donc mu nek match bu métti Alpha ba léegi match bi donc match bu serré la bu méttee métti non non non non mënul ubbeeku parce ah. que calcul bi bari na ci ah, ñaari équipe bi dañu physique tactiquement aussi entraîneur yi ni ñuy taxawee dafa baax Alpha Acha intada Gabriel, peut-être un sang. La balle qui va tomber sur son partenaire, Mouzeko. Décale le coup, donc calme moyen, Etienne, Mignon. Voilà. Il va changer de côté pour Ibrahim. Le contrôle manqué, Sougene, Diallo Nyoremon, ballon Miguel, il fait la force à Canet, à Moya, évidemment, à le milieu centré droit. Alors Mohamed euh, Nour, à ce coup franc rapproché, pour l'équipe de Dialoré, à Canet Moya, Abdoulaye, qui va centrer pour qui Pour son partenaire. Et que la balle a été. ay Abdou Abdou a à centrer dafa dafa dafa bëggoon defarwaat moo tax Abdou dafa bëggoon defarwaat xëy na loolu moo vraiment centre bi ñëwul Alpha.

Ah moyen, Ibrahim, mauvaise passe. La balle est récupérée par le latéral gauche. L'arbitre qui laisse l'avantage par Vincent Diata pour Gabriel. Ballon perdu et que l'arbitre qui revient sur la faute d'Akradjaï. Ah, très bien arbitré. Ouais, il faut de sur sur Moyen Gabriel bien. Très, bien arbitré de la ah. part de Mohamed Top, euh, l'arbitre central de cette finale alpha. L'excellent arbitre. Ah oui, il est excellent Mohamed Top, le jeune frère de, de Omar Martop. Ah, de, son, euh, jeune frère euh, Mohamed Top. di nuyu yaayam maire Kati Diop xam naa ne jombul mu ñuy seetaan Alpha. parce que ah, bi ñu nekkee ci rajo mu ñuy seetaan mais bi ñu demee ci télé bi aussi dafa jël bagaasam. ànd ak ñun ànd ay jël walisam ànd ñun. <laughs> kon maire ñu koy jaar.

Karambay qu'on n'a pas vu à Accra. Ah oui, pas encore, pas encore. Pour le moment. Ah oui, mais xam nga xam nga lu war ni c'est parce que jotagul bal jotagul bal te dafa wéet ci kaw loolu moo tax entraîneur bi andi dindi 4-4-2 bi def 4-3-3 voilà pour que vraiment ñu mën a retrouver équipe bu bi pour ñu mëna am opportunité aussi djégué camp yi parce que c'est très difficile pour Jalooré pour que mu mëna def différence ci kanam donc ak trois attaquants yi xeyna solution mëna am mais Alpha muy muy muy muy muy muy ah, muy muy ne ku ci ci ñaar match bi ko c'est et c'est euh, Gabriel qui va la jouer la déviation Albert euh, pour calmer. à ah, moi, euh, qui va se dépasser, qui ne passe pas. Avec le retour en défense de oui, Moyo Khalifa qui va leur remonter cette balle. Khalifa, mauvais sport. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de mouvement, Alpha. Il n'y avait pas de mouvement hein. de la part. Ah oui, non, mais il n'y avait pas de mouvement quand même euh, de la part de ses partenaires, Alpha. Parce que joueur boy balle aussi. Il faut un mouvement. Attends, ah, ça, Diator. Si cette balle, ballon perdu. Le coupé par Ismaël. Ismaël, qu'est-ce qu'il va faire pour euh, Khalifa. Donc il est Oui, euh, venu en retard. Ah oui, ah, il a l'agressivité, mais il faut pas. L'arbitre lui donne le carton jaune. Il est hein, très agressif, Alpha. Un très bon latéral, très agressif. Défensivement, il est bon ah, solide défensivement, mais euh, il, n'hésite pas à prendre son couloir aussi. Ah, ah C'est un, carton jaune mérité, Alpha, parce qu'attaque pas derrière là, jeu dangereux. Pour Etienne euh, je c'est rapidement jeu. pour l'équipe de Dialoré. Attaque Ah, Moya Ibrahima qui va faire une passe latérale. Ah, pour ah. Abdou Ndoye. Alpha, Alpha, Alpha Diallo rek ñëwan dank dank. Abdou ah, qui va centrer. Ibou Ndoye. balle. Ah oui. Ah, pourquoi Moudef Pisnadi Alors qu'il avait la possibilité vraiment dóor bal bi ma am doole. waaw effectivement mais bi mu defee contrôle bi boo seetloo ay ay adversaire am dafa contrôler rek ñëpp daw ñëw góol bi daw di génn si naan may ñu ko temps bu bàyyi bal waddaat loolu moo tax mu enchaîné bi. vraiment c'était cadré aussi c'était cadré mais ah, ah, ah y avait y la vigilance aussi du gardien de but Alpha. ah, ah oui mais quel contrôle de de de de Pipo Ndoye Alpha. quel contrôle de Pipo Ndoye Alpha. à C'est lui qui a eu euh, tout à l'heure vraiment une occasion nette. Ah, le corner à euh, sortant, le contrôle manqué sur le deuxième ballon. Ah, Khalifa pour euh, calmer. Ah, Moïse Barnet qui va décaler. Ah, pour calmer. Ah, moi, oh, ouais, malentendu. Il y avait un euh, malentendu entre Kalnemoy Ibrahima et ah, ah, son partenaire Kalnemoy Foukondoy. Et qu'à l'arrivée, la balle euh, qui sort en 100 mètres 50. ay Ndioufa Boy aussi depuis depuis Arafat xam naa ne deful deful deful na déplacement Ndioufa mais xam naa ne moom ngi ñuy seetaan même Abdou aussi docteur Abdou ah, le ah, nga xam ne moo nekk ci pharmacie ah, bi nekk Arafat moom it docteur Abdou c'est un boo xam ne deful déplacement moom moo ñuy xaar à pharmacie ba donc ñu koy nuyu du nuyu ñi mu nekkal ci pharmacie bi yëpp Alpha. voilà El Hadj Ndiaye suñu seet baal pour Khalifa ñoo eh, ma jox ko ne mooy Pima Ndoye Pima Ndoye mais Pipo qui est en train de revenir dans cette rencontre Alpha. En tout cas, l'équipe de Dialoré est en train de vraiment de revenir dans cette rencontre en deuxième période, à première période de Dialoré, deuxième période de Deuxième période pour le moment Alpha, pour le moment. Ah, pour euh, l'équipe de Mais il y a toujours euh, une excellente équipe de Gelawar, très bien concentrée, très bien en place Alpha. Ah,

permet a kane moƴa abdoundoy a pour no arbitre a refaire fi mu touché fi mu touché ballon bi si ginnaaw la ko waroon touché aca retouche ballon sorti encore par Ibrahima Guelewar gi gën a avancé par très bon milieu de terrain Alpha Ibrahima a ah, moya ça c'est le Selbal, et fort. Non, là, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre qui ne dit rien. Alpha, c'est un arbitre de très haut niveau, Alpha. Il va ah jouer ah comme Ligue des Champions. Ah oui. Attends, ballon pour Hakane. On a perdu. Attends, en profondeur, directement dans les bras. Adé Ndiaye qui relance pour son latéral gauche.

La qui pour qui Pour son pour euh, Qui va Il Il est bon. Ah, mais, Alpha, quel milieu ah, Quel milieu Il, est, partout à hein, ah, ce Il est mobile Alpha. Etienne pour son grand frère. Le dégagement de Ah, moi, Ah, pour euh, Avec Etienne euh, Bindo. Etienne Qui a nommé instant. Insta Diata pour son partenaire euh, Mohamed. Attention Mohamed, Mohamed qui va frapper Ah mais c'était bien joué. De la part de Mohamed Mohamed avait fait la différence face à ses, euh, adversaires. Alpha euh, pour se retrouver en face à du gardien de but de, de pour déclencher un tir. Ah, qui n'était pas encadré Alpha. Et c'était bien joué quand même de la part de Mohamed. Ismaël Assay, sur cette balle, mauvaise passe d'Ismaël. Mauvaise passe de euh, Aïe. Pour essayer de trouver un partenaire, calme moyen, Dada. Pour un d'attaque il fait une mauvaise euh, passe. est-ce que El Hadj Ndiaye ki dégage ñaari équipe yi nga ni ñu solo na de. torop garmi moo leen solol marque garmi la. ah moo leen solol xam nga garmi xam nga marque garmi. mooy ah, ah, notre directeur notre notre notre jeune directeur. non dama bëggoon nga wax rek xam naa la. ah <laughs> moom moom garmi. moo sol ñaari ASC donc ñaari ASC marque garmi la ñu sol. moo tax may rafet na ak. Ah, may trop. Aïssa Selbal en profondeur tout à l'heure manqué antenne ma ne ko yow est bi. xam nga lu ma tontoom mu ne maa ngi seetaan euh, Ligue des champions entre Paris Saint-Germain ak Dortmund. effectivement xam na ne du ko xam na ne match bi du ko raw Alpha. voilà assez ballon pour calmer mooy Albert contré aca daa doon da koy bàyyi mu gën a tuus. xam na ne match bi du ko raw. waaw le jeune directeur Pape Mar ñu koy nuyu bu baax. ñu koy bu baax a baax. Ah, ko bëggee en may rafet na Alpha. Ah, garmi vraiment seen marque bi macha allah. Ah, joli aca daa doon pour Gala la talanoon pour Etienne. Ndo daana daana lañ ko lu arbitre wax nee na touche la pour waa Jalooré passons latéral euh, gauche a du El Hadj Ndiaye El Hadj mooy Pipo Ndoye ki fait une mauvaise passe ndaxte euh, ah Gabriel il ah, non c'est non c'est un excellent un ah, jour ah. un très bon capitaine Gabriel Alpha. très bon capitaine. pour calmer moi Albert sur cette balle Il faut qu'il se dégage Bipondo qui perd sa balle attends Gabriel encore qui se bat pour récupérer cette balle. quel jour Gabriel Arbi qui les avantage dans les la qui ne dit rien et que pourtant Accra il y avait que faute. Pourtant, il y avait fort sur euh, Gabriel, mais l'arbitre central n'a pas ciblé ce. Euh, Alpha, Nenal, Mohamed Top, l'arbitre central de cette finale, euh, c'est un arbitre de très haut niveau. C'est-à-dire, d'où le play ciblé. Mohamed, il va jouer. xam nga Ligue des champions boo fa demee arbitre ya nga fay fekk niveau bi ñuy arbitré bokkul ak championnat donc c'est des des arbitres de très haut niveau loolu la c'est un arbitre qui xam il parlait très loin Mohamed Top. il a beaucoup d' mais mais Accra si cette action de. Ah, il y avait faute ah, ah, il y avait faute il fallait le soulever c'est un excellent arbitre kon daf très arbitré comme arbitre anglais <laughs> xam nga anglais yi voilà merci à notre euh, grand frère et ami fidèle euh, téléspectateur de la télévision qui a amené Amaya euh, Mamadou Kelly vraiment il est en train à nous d'une sur la télévision. effectivement Kelly ñu ngi kaa nuyu di kontaan ci Euh, ñuy remercier suñu partenaire yàlla parce que télé aussi dafay da fay soxla euh, ngay remercier ses ah, partenaires voilà mu ngok euh, nga xamné moy ki nga xam moy mooy pap pap sen pap sen nga xamné ne moom moy moy mooy borom mom vraiment commerçant la bo xamné amna place marché central bu bu bu Rufisque ci mbedd bi nga xamné mo jëm mo jëm ci fi jaayé ganar ganaar yi Alpha ah muy 3 ab ah muy a ah, sante Serigne saliw a ah, business sante Serigne saliw boutique parce que magasin la yor bo xamné ne ah, fay jaay alimentation générale maanaam ravitaillement lay jaay donc euh, vraiment jakarlo ak euh, centre commercial bu à la Beba nga xamné ne lañ tuddé légui centre commercial Rasoul donc euh, képp ku bëgg ravitaillement bo démé fofu di nga am mu ngi nekkat aussi ci ci HLM jakarlo ak monument à pabou ba Alpha Mohamed pour euh, Pimondoy qui va chercher euh, peut à Khalifa. Attention, c'est le ball Khalifa, l'arbitre qui est l'avantage. Et que dit l'arbitre Penalty Penalty euh, Penalty pour Dialoré. Sur la première frappe. Sur la première frappe. Sur la première... frappe. y c'est la première tentative de, de Khalifa. Il y avait accrochage. Il y avait, il y avait quelque chose dans cette surface de ah. réparation. Mais il faut que vous fassiez un ralenti. Nous avons Alpha. Alpha, Kholatal, vous faites un ralenti. Il y a ah Voilà, Alpha. Nous revoir euh, ralenti. Voilà. On y notre, euh, notre technicien, Hassan Ning. Alpha Hassan est là pour nous, pour nous, euh, pour nous le montrer, Alpha. Hassan Ning, il Alpha 6 pour que nous sachions ah, s'il y avait pénalty ou pas Alpha. Mais il y avait quelque chose, il y avait accrochage dans cette surface de réparation quand même. Mais on va revoir tout ça Alpha. on va revoir tout ça Alpha pour voir. Euh, ah oui, ah oui, il y avait pénalty. Il y avait accrochage entre le gardien de but de, de, et Khalifa, l'attaquant euh, de Galoré, euh, dans cette surface de réparation Alpha. Donc euh, euh, c'était encore, euh, c'est encore très bien arbitré de la part de, Mohamed Tob, l'excellent arbitre. On revoir Ah oui. On revoir dans l'intervalle. Ah, Khalifa qui récupère. Qui touche la balle. Ah oui, il a été percuté par le gardien. Ah, ah oui, il a été percuté par le gardien. Il y a une faute. Donc il y a pénalité indiscutable pour, l'équipe de Dialoré. Chapeau à, notre technicien. Le grand réalisateur. Ah, le grand réalisateur Hassan Le grand réalisateur Hassan Le grand réalisateur Hassan Nying est en train vraiment de, faire euh, un excellent travail, Alpha. Galaxy de Fanfar. Non, de Fanfar. lui file le de l'air. <laughs> Alpha file le lépp di xewee file fii ah, ah oui il ngi Samba xoolal ah, ah oui c'est bien introduit dans l'intervalle pour retrouver Khalifa qui était bien placé et qui va très vite Khalifa il va très vite il y avait penalty, indiscutable. Merci notre réalisateur. Merci à Sanding, notre réalisateur. Maintenant, est-ce que... Maintenant, est-ce que... Est-ce que l'équipe de Dialoré Alpha... Est-ce que Dialoré va être à devant Attendons de voir. Attends de voir. Attends de voir euh, Accra qui va tirer le pénalty Alors là, c'est Galoré. Alpha penalty faut pénalty bouddhiste, Alpha. parce que Accra. Ah, l'idée c'est aussi de parler tout le monde, Accra ah li desoon là temps bi bareetul monde. ah oui parce que. quand le match bu méttee méttee match bi amul amul ouverture bu bari. penalty euh, c'est à la quatre e la minute parce que nous sommes ah oui. à la quatre e dixième Alpha. c'est-à-dire qu'à deux minutes de la fin c'est le Jaloorem penalty. c'est le Jaloorem penalty. Mais qui donc, va donc, le tirer donc, ah, donc, ça sera un penalty euh, décisif Alpha. Qui va le tirer Ah, bon, mais Alpha, on va boo demee waa waa waa waa waa waa Gelewaar yëpp a ngi ñaan pour mu bañ a dugg. mais Arafat boo demee ñëpp a ngi ñaan pour mu dugg. mais Oumy Ndiaye gisuma ko waaye xam naa mu ngi yor kurus gi di ñaan. mais Mimi Kole Diop xam naa ne mu ngi ñaan. mais Ndeye Wali Thiam xam naa mu ngi ñaan. ñoom Aïda Diallo ñoom ñoom Rokhaya Ba. madame Sall xam naa ne mu ngi ñaan. c'est un penalty di soxna si Pape Sall. c'est xam naa ne. Dieyna baa ngi ñaan aussi xam naa ne Ndeye Cheikh Ndiaye ngi ñaan. en tout cas Khalifa xam naa ne madame Ndiaye ngi ñaan tamit. madame Ndiaye ngi ñaan parce que doomam a ngi si stade bi di seetaan te supporter Diallo teg bal bi mais est-ce que gars yi noonu ñuy def xale yi dañuy teg ba yàgg ak jóge fa keneen ñëw Bibo Ndoye nga fa xalifa nga fa xalifa moo jël bal bi tamit mu nga fa Karo nga fa yaakaar naa ne Alpha c'est un penalty très difficile très difficile C'est Karambay. Ah oui, Karambay, ah, le buteur maison de cette équipe. Alors Karambay, le buteur maison de cette équipe. Ah, Est-ce que ah. Karo va rentrer dans l'histoire, Alpha Attendez de voir. Attendez de voir. Est-ce que c'est Karambay Adi Jarbat, c'est euh, de Abdou Akarim depuis France. Ah oui, Karambay. aca Karima. en tout cas gisaguma ko door penalti. teg bal bi mais xam naa la mën naa dugal but. mais gis Alpha. loxo si ndigal yi wala jàkkaarloo Sané. est-ce qu'il sera décisif Alpha. attendez de voir. Adama Ndiaye mooy le potier de Guelwaar. arbitre central bi kenn mooy top dem na am na lu ko. aca kenn mooy Karambaay. élan bi xawul sori. Karambaay. day xaar arbitre soufflé. Karambaay arbitre soufflé Karabay Karabay Karabay qui lance, Karabay Karabay qui tire qui rate qui rate et voilà lui Aïe Heureusement ah, Heureusement Heureusement pour Karabay Heureusement pour KO Le buteur maintenant de cette équipe Alpha c'est malheureux vraiment pour le gardien de but Alpha. C'est malheureux pour le gardien de but euh, de Gelowar Alpha ah oui demoon ah mais Arrêtez na bal bi Alpha 6. pourtant arrêtez na ko Arrêtez na bal bi Alpha 6. pourtant war na arrêté le ah oui ah oui. dafa jàpp bàyyi. dafa jàpp mu dafa ko jàpp mu jëriñ ci Alpha ah, dafa jàpp bàyyi. ah c'est vraiment malheureux. c'est vraiment malheureux. Hein. et dommage euh, pour le gardien de but de de Guelewar. qu'on demande de ci trajectoire bi repousse na ballon bi Alpha 6 mais bal bi daf ko rëcc heureusement pour Karombay le jeune buteur euh, à maison de C ASC Alpha un excellent attaquant, un excellent buteur, un redoutable buteur, Caro. Ah ouais, il va peut-être Alpha donner la victoire à l'équipe de galore. À l'équipe de galore peut-être Alpha. C'est pas encore fini. Tout est encore possible Alpha. En tout cas, c'est match bi Desno, t'as na temps bi des aussi euh, additionnel bi des Desna aussi euh, temps réglementaire bi Desna autant pour moi que additionnel Alpha 6. donc tout est encore possible. voilà tout est euh, possible. Guelewar pour revenir au score. Attaquant Moya euh, Gabriel et Kayafort. Et Kayafort sur Gabriel et Kalab va donner le carton. ah kenn mooy euh, Karim Diop. Alpha Alpha xale yi nañu def ndànk nañu def il faut ñu calme. voilà Karim Diop muy muy jooru Jaloore ak jooru kii yëpp nu mu tudd Guelewar. donc euh, joué nañ match boo xam ne match bu correct match bu méttee métti nag si ñaar équipe yëpp. Karim Diop en tout cas Alpha des deux ku gagné ku gagné si ñoom ñaar. mérité nga gagné mais ku ñu gagné démérité wu parce que match bu metti la boo xam ne kenn xamul woon ba bi penalty bi am. kenn xamul fan la parce que kenn dominé wul largement bu équilibré la woon boo xam ne tactiquement ñaari entraîneurs yi ku xool équipe bi xam ne liggéey nañ lu bare bare bare alf waaw xam nga genre match écran ah détail ah, mooy euh, penalty bi xam ne ah, ki xam ne mooy Khalifa provoqué na ko ah, ba arbitre euh, jox ko ba permettre ki xam ne mooy Karambay ko mooy yaakaar na sax ne raté na ko naka la góor ñu jàpp euh, ko bal mu jënd ko si xam ne mooy si kaay on va suivre le Ah, ah, Gabriel oui, ah, Gala, peut revenir, Alpha. Ah ouais. Ah, peut revenir dans cette rencontre. Attention. Gelowar peut revenir dans cette rencontre, Alpha. xaaral ma Alors, sifflé capitaine de Guelewar Kébé ah moi, euh, Gabriel Bignon. Gabriel Alpha, voilà Papa Ndiaye Alpha. Oui. Ah, Papa Ndiaye, euh, un excellent gardien de but Alpha. L'un des meilleurs de sa ah génération. Ah, oui, l'un des meilleurs de sa génération, Papa Ndiaye. Mais il a préféré laisser, laisser la place à son à jeune frère. À l'autre Mais Papa Ndiaye, Papa Ndiaye, coach Alpha. Papa Ndiaye, manatul tok taxawul Alpha 6. Attends, va le Ah oui. Et c'est euh, calmé. Ah, moi, il y a Etienne euh, Bida. Docteur euh, Gabriel, donc Gabriel Menon. Gabriel, dans le Voilà, il faut, il faut chercher un penalty. ah oui mais du nii du nii lañ koy amee aussi euh, ah, Gabriel. du nii lañ utee penalty yi. ah oui ah oui parce que waroon na mën a garder ballon. Gabriel. il a trop effectivement effectivement ah Gabriel. c'est un excellent arbitre arbitre. ah c'est ball pour Diallo euh, qui va le remonter par euh, Mohamed Sambon est-ce qu'il va passer Mohamed qui passe xaw na fàttali ba jëlaat la ko daanaka lañ ko. a ñi nga a par instant yokk a sur instant Diatta quel joueur Alpha Oui, instant instant il est excellent il est énorme mais le milieu récupérateur Alpha de l'ASC Ah, Moi Ibrahima oh Ibrahima Alpha un excellent ami de terrain aca le coup fort la déviation de Daouda et la Tidiaye qui se dégage en touche aca tout pour Galawar, par Kane moi, Daouda jox na Mohamed Diouf pour Daouda qui va centrer dans la passion, repoussé

C'est un très jeune joueur, un très jeune latéral gauche. Ah, il est très sûr, euh, très costaud derrière, mais aussi Alpha. Il n'hésite pas à prendre son couloir pour, euh, apporter en plus à ses attaquants Alpha. Ah, ah, regardez Tafa, Tafa l'entraîneur de Diarré. il est en train de faire deux changements. ah donc dafay génn Kane. Ah, Karim Karim parce que il a un carton jaune. waaw Karim dafa am carton dafa énervé. voilà il a un carton jaune ba pare dafa énervé. donc ça veut dire que c'est bon. ba pare dafa énervé. voilà ils sont deux milieux maintenant. waaw ils sont deux milieux. day génne Karim ils sont euh, Papy Ndoye et Karim. waaw après pour mettre peut-être. un, autre défenseur central, plus un milieu défensif, c'est prêt pour essayer de conserver le but déjà marqué. Effectivement, effectivement, parce que Terry l'a dit Terry. Terry, c'est un excellent milieu défensif aussi. Il peut jouer aussi dans l'axe. Terry, il peut jouer aussi dans l'axe. Assassin ah, Ball, Gelawar, par Cham, euh, son partenaire Ibrahim Abay ah, ce Kamne, à ah, moyen Terry, qui va décaler pour Mohamed. Mohamed, qu'est-ce qu'il va faire Contre-orienté, Mohamed, il va provoquer. Mouy Khol Kalay le Kalay donc son partenaire À un moment, il est centre en La défense. À de vont essayer de dégager. C'est fait. Mais le ballon encore récupéré. Terry, par, Terry. Par Terry. Il va chercher Khalifa. Et qu'il y a urgent. Il y a urgent. Rapidement joué par euh, l'équipe euh, de Gelawar. Balbansi qui a le moyen d'Aouda. Mounouf contrôle. Il est excellent. Il est excellent d'Aouda. C'est un sacré joueur dans Dans l'équipe de d'Aouda. Contre et qu'il y C'est un sacré joueur Alpha d'Aouda. Oh, quel joueur Alpha. Il est ce petit numéro 10 c'est rassemblement de cette équipe de ah, Gelawar Alpha. Il est bon. Il est excellent ce garçon. Ah, il est bon. Ah oui, il nous régale ce garçon. Et Carmi de euh, l'arme centrale, encore qui donne un autre 4 zone Ah, calmez Ah, moyen, l'eau de nouveau entrant. Attends, ah, on va suivre le coup franc. Un oh, coup franc assez ah, loin du but à ah, du potier À de Dialoré, qui a nommé la Ah, qui a pris euh, la place euh, cet après-midi de Canet. Ah, moi, euh, Papa Ndiaye. aca no bene jour gele wara to bu daanu ñu koy xool est-ce que arbitre quatrième arbitre joxe na temps additionnel ak ron gisaguma ko Alpha gisaguñu le ah, temps additionnel on est à la cent à la centième minute. ah oui ah oui parce que nag arrêt de jeu bi dafa bari aussi. Accra joué gu nañu téeméeri minute. waaw arrêt dafa bari. ba pare match mu arrêté dafa bari. xam naa góor dafa bari aussi. xam ah, ah loolu moo tax dolli ko. ki nga xam ne mooy l'excellent arbitre. Mohamed Tata le Oh, di doom si oh, doyen Pambaay. waaw doyen Pambaay xaritu xaritu euh, fo Badara Mamaya Sène Alpha. voilà donc euh, ñu ñaan foofu ne yàlla ko gënal fi mu jógee. am solo la waa. bu am solo Alpha la waa Guelwaar qui peut décisif Alpha. et si c'est bien tiré. Ibrahima Mbaye moo koy waaj a doon si c'est bien euh, le défenseur central sur ce coup franc. la balle qui va tomber sans problème dans les bras d'Ibrahima Ndiaye. ah ouais un excellent gardien aussi Ibrahima. Un excellent gardien aussi, Ibrahima. on me signale que ah oui de Djoubo. ma bi passé final bi moo ko góolu. voilà Djoubo Djoubo Chelsea. voilà ah oui. si selon dégagement. alors Akra Ndiaye c'est terminé. Akra Ndiaye c'est euh, terminé victoire. de Dialoré à devant euh, Kanoumaya Guelwaar par 1 but à a été inscrit à la 88e minute milieu à À part calme à moyen euh, le meilleur buteur à euh, déclarer Kane, à moyen euh, Kalombaye. Ah ouais, encore Kalombaye Alpha. Kalombaye face à Medjour, Kalombaye face à Idéal de Kérissouf. Encore Kalombe Alpha dans cette finale face à Gelawar. Voilà. À qui euh, permet à son équipe euh, de remporter euh, la Coupe Alpha. Donc chapeau, bravo à l'équipe de Dialoré. Et chapeau vraiment à Kalombe, l'excellent attaquant Alpha. Voilà, donc à je te laisse d'aller avoir à l'entraîneur et les autres réactions. na Akra Ndiaye a di jëli yeneen réaction yi voilà di jëli ay réaction du côté de Dialoré voilà à vainqueur de l'édition 2023 devant Guelewar par un but à zéro Dialoré euh, après 2018 finale qui va à la finale 2023 gagné ko regardez les supporters de Galoré. Galoré qui a fait le doublé cette année Un cadet à Seigneur un en cadet à seigneur. senior cadet union gagné la finale la finale cadette ASC Dialoré le gagné la finale senior. Galera a donc euh, cette année l'équipe de Galera a fait un doublé mais ñi euh, ah, non pas de vérité ah, c'est le premier demi-finale c'est leur première demi-finale il faut les encourager ah, parce que vraiment ils ont fait un parcours exceptionnel cette année à l'équipe de Guérévar. Ah, c'est pourquoi vraiment ils n'ont pas démérité ça. C'est après-midi devant la grande équipe de Galoré. Que nous félicitons au passage. Ah, vraiment cet, après Ah, c'était vraiment une finale de coach. Vraiment, c'était une finale de coach. Maintenant, finale, où Nyari Kouchi Maglawon. Ah, moi, ah, euh, travail du côté de Galoré. Ah, a euh, Kamé, moi, euh, Pépéton. Adi à côté. Adi à l'avant. Donc bravo, bravo, bravo aux deux entraîneurs. Ah, bravo aux deux entraîneurs. Moi, ah, moi, vraiment cette année, ah, ils ont fait d'excellents travail ah, pour mériter à revenir en finale. Mais le meilleur a gagné. Qui est le meilleur C'est Dialoré. C'est Dialoré qui est le meilleur cet après-midi devant. Aïe xanaa Jaloore nga faral. voilà Seynabou <laughs> donc Seynabou a se terminé euh, au ici au stade Ngalandou ah, entre euh, euh, Jaloore de Arafat ak ki nga xam ne mooy mooy Guelwaar a décidé sëñ Mansour donc ñu ñu jéem am donc ñu jéem am la réaction des deux entraîneurs peut-être Pepito après Tafa Gueye pour ñu ñu am la réaction de Pépito d'abord. Après, nous avons aussi la réaction de, de voilà, parce que, en tout cas, c'était un match euh, très difficile, c'est nous. Euh, c'était un match euh, très difficile, mais finalement, l'AIC Galloré l'a remporté face à l'AIC Gallois. donc, on peut dire que pour la saison 2023, la zone 1B, c'est l'AIC Dialoré qui est championne zonale de cette saison. Voilà, mon frère est là. Mon ami frère Pépito, l'entraîneur de, de coach Mangley Mangley. félicité ci ni nga indee équipe bi di la encouragé parce que gis nañu gis nañu match bu métti boo xam ne xam naa ne ñaari entraîneur bi liggéey nañ moo tax métti woon na trop ci Guelwaar métti woon na ci Jalooré te waxoon nga ko waaw waxoon naa la ko bi ñu ñëwee waxoon naa la du yomb si ñun du yomb si moom parce que tactiquement ñaari équipe yëpp dañuy liggéey bon Tapha nag réussir na pareem parce que dugal na ma but man dugaluma ko but voilà noonu et eh, ma ko koy ma ko koy dama ko ko dama ko ko yéene félicitations à Tafa et eh, sérieusement su ma keneen gagné woon dina ma metti. sa frère la waaw mais Tafa moo ma gagné. da nga ko bëgg mu bëgg. voilà loolu la Tafa c'est mon ami c'est ah, loolu xale yi dañ si war a jàngat. waaw non football football moom laay wax à chaque instant xale yi dañ leen war a yaraat xale yi dañ leen war a war gis nga mag ñi nañ leen di wax passé yi ñuy xam. parce que xale yi euh, des na daal yar bi des na ci ci kër yi. mais sa équipe démérité wul xaw ngaa naaw ak football match bi métti woon na. c' est très difficile. waaw c' était difficile. mais ni la ko yàlla tuddee. encouragé sa xale yi. waaw yàlla baax na yàlla baax. vraiment démérité wuñu. yàlla baax na nañu na waa Guelwaar yëpp génn teeru leen parce que ils ont du. merci beaucoup coach jërëjëf. je vais avoir euh, euh, la réaction de Tafagui, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est de Tafagui, euh, l'excellent entraîneur à Tafagui, à coach. Coach, d'abord, félicitations. Merci beaucoup à Grand waaw mais coach euh, coach nga joué nag ngeen joué match bu méttee métti. tactiquement ku xool ñaari équipe xam ne ñaari entraîneurs yi liggéey nañu. waaw dañoo am ñaari équipe ñaari entraîneurs yu baax la moo taxoon ñu xam ne match bi day métti. xam nga loolu moo lay wan kon Rufisque am na potentiel. am na potentiel ak ren Rufisque am na potentiel ku xool équipe Pébido nga xool Jaloore ni ñuy nga xam ne eh, place sur le tactique léegi nag différence bi foofu jógee soit wala nga am bal arrêté dugal ga ñun la yàlla def ñu am si bal arrêté dugal ga mais ñaari équipe yëpp kenn de mérité wul ku nekk mënoon na gagné match bi c'est bon match waxoon naa leen match match match neex lay nekk. mais gis naa ne premier mi-temps bi 4-4-2 nga indi en deuxième mi ah, nga nga gis xëy na ah, ne si kaw ah, xawoon na des tuuti maanaam militaire yi gunge ñu assez créé ñu surnombre nga dindi système tactiquement nga dindi benn militaire yokk beneen attaquant. waaye il la fallait parce

yokk benn attaquant ah, pour que ñu am surnombre si kaw parce que occasion yi ñuy rafet da ay demi occasion la ñu am ak yooyu mais gëm naa ni bu ñu yokkee euh, euh, defee surnombre si kaw mën nañu dinañu amaat yeneen occasion te woowaa dinañ dugal bii bi. merci coach félicitations. merci. ah je suis avec le, buteur de maison à Kalombay. Ah, c'est l'excellent buteur de cette équipe de Dialoré à ah, a fait la différence face à Medjour à ah, Kalo a encore fait la différence en demi-finale face à Idéal à Dekerissouf et il est encore il a encore fait la différence à cet après-midi face à Guelewar en finale à Kalo après Ndamli. mon frère mon frère xol bu sedd guy rey xol bu sama xol toyna trop Sante sunu équipe bi bu baax solidarité fi Kontan nasi, si to nasi na si trop trop trop mais nak li yeb nak waxon na lako ko au début nee la day liggéey rek day liggéey après li def rek xam nga baax na quoi ko deug yalla mais rek kontan na si wajalore bu baax a baax meri. ak maire nyom, na si ñom moom est ce xamul lumay wax sama xolu fess billaay sama xolu fess legi lan ngay lan ngay wax euh, euh, sa parents yi lay setan sa mbokk yi ak wa Arafat yi nga xamne ñu leen di xaar. ak euh, wa koloban fan. Colobane jàppale nañ ma bu baax a baax. guddi sa cosaan waaw sama maa ngi nuyu sama ñoom maam. sama maa ngi nuyu sama ñoom maam. Badara Mbaye maa ngi koy nuyu. bi dem tëgg sànga Pa maa ngi nuyu bu baax a baax. maa ngi nuyu Mbaye ñëpp sama turandoo Karo Mbaye maa ngi koy nuyu Ameth Mbaye Pam Mbaye ñoom ñëpp bàyyi ma kenn su ma limee juum maa ngi remercier tamit sama copain Khalifa li yëpp nag tey moom la. waaw li moom li yëpp moom la jël ko rek jël ko te yàlla tax li yëpp tey moom la li may def nii yëpp moom la kii la wax dëgg yàlla lépp kii la. merci jërëjëf Karo euh, félicitations Khalifa Khalifa. Khalifa ngeen joué final bu méttee métti. tactique tactiquement match bu métti. non match bi méttoon na trop trop trop ndax équipe bi ñu i joué muy Guelwaar boo xam ne dafa nul équipe boo xam ne dafa faible. usine très bien. bu baax a baax a baax a baax a baax. mais final bi métti trop trop trop trop mais alhamdulilah ba si sortee jël coupe bi. mais bi ngeen bi ngeen nga am fi ne Khalifa. non kontaan rek na man bii mooy sama première fois may dem final. mooy sama première fois may dem final yàlla. mooy sama ma jël sama premier trophée te xam naa mooy sa mooy doon sama dernier trophée na instant bi nawetaan pare naa si quoi. dañ ma da nga uh-huh, uh-huh. TFC. oui oui oui loolu la quoi dañ nii rek pour mooy loolu en plus maa ngi remercier waale sama ASC de cœur quoi ASC Castors di leen souhaiter bonne chance seen match contre ASSEC en route vers la victoire incha allah fi indi Castors dañ fi indi mooy sama équipe de cœur quoi Castors laa màggee fa laa yaroo defee lépp tey lu ma doon Castors moo tax tey lu ma doon Castors moo tax amaana jógee naa fa nag ñëw jaloore bëri na ay affaire yu xew mais yooyu yëpp garaaw yooyu yëpp dañ koy fàtte ñu xool nekk suñu kanam en route vers la victoire pour l'ASC Castors. mais lan nga gisee innovation de taille bi prendre à part vous êtes les meilleurs quoi, vous êtes les meilleurs sur tous les plans. C'est une image, l'air, c'est un commentaire normal. Machallah quoi, nous décidé de dire ñaanal télé bi gën a màgg télé bu mag réew mi C'est parce que si barki Seydina Mohamed kontaan nañ si yéen trop trop trop kontaan nañ si yéen. jërëjëf jërëjëf donc xaaral ma jéem a xool bu fekkee mën réaction Gabriel aussi ah, ma am ko parce que ah oui ah mu ngi noonu ah docteur Modou Amar maa ah, Gabriel. Gabi, vous n'avez pas démérité à Gabi. Le capitaine a courageux de cette équipe de, de Gelawar. À Gabi, a démérité ou len. L'ingénieur on a Match bi dafa tactique, match bu metté metté entre ñaari ASC yu mag ak ñaari entraîneur yu mag. Ah, finalement à ah, qui mujjee gagné ah, Jalooré mais démérité wu Gabi Oui, mais c'est ça le match bi nekk na match boo xamante bon bon c'était trop équilibré bon, na calcul amoon na à mon rivalité rivalité saine on s'est beaucoup donné après la chance on nous a pas souri aujourd'hui On koy sant yàlla di wax ni le meilleur est à venir di féliciter gars di encourager samay gars ne ñu redoubler d'efforts encore perdu c'est une équipe jeune samay petit frère frères ci nekk ak sama quel grand frère on a on a qu'à continuer le travail le maire reste le à venir félicitations à Dialoré. En tout cas vous avez une excellente équipe Gabi. merci beaucoup merci beaucoup vraiment. vous êtes vraiment à la hauteur. merci beaucoup merci. leen encouragé encourager vous n'avez pas de mérite. d'accord merci. chapeau à vous. Jeff. voilà Gabriel a est voilà donc docteur Modou Amar wax waaye tey dinaa wax loo voilà docteur Modou Amar waaw il faut wax loo ko ah le grand ah, maa ah, maa ngi lay fay baax grand Accra. waaw mais docteur après ndam lii waa contentement waaw mbégte li ñuy liggéeye pour quartier bi la ak xale yu ndaw yi surtout xale yi. Galore boo gisee dafa am une innovation presque xale yi ñoo géré ñoo ñoo ñoo géré équipe bi ba pare jox cër mag ñi mag ñi di ñu xelal ñu ànd ak ñoom. boo gisee ñëpp a ñëw jaloore bu njëkk bi maanaam les anciens ñëw nañ ànd ak xale yi waaw moo tax ndam li di neex quartier bee ko moom xale yee ko moom ndamu xale yi la ak maire yi gis nga nuróowaale yi maire yi def ci koñ beeg yooyu yëpp macha allah moo tax nag yàlla victoire rek la ñu waroo mën a fayee quoi tey li ñu ci match bi dafa metti daj nañ ci lu méttee métti métti mosuñu ko daj ci match ci histoire footballu jaloore li ñu daj ci match bi ñun mosuñu ko daj ci match moo tax tamit bu ñu amee ndam li tamit du ñu bett ñu ci sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax sa madame mu ngi lay seetaan waaw mi ngi may seetaan bu baax maa ngi koy nuyu madame Amar borom ceeb yu neex yi waaw maa ngi koy nuyu bu baax léegi euh, maa ngi aussi encouragé Gelawaar parce que ñoom it ils ont perdu dans la dignité ñoom it ils ont perdu dans la dignité football nañ gagné nañ leen c'est le sport yalla na leen yàlla may avenir bu gën li ñu nekk ni ñu nit ndam li jig ñu ñu dem arafat fété ji ko dank dank dank waaw dégg lon ngay wax wa wa kër ga sa wa kër yi lay xaar pa ba nga fo maire ba nga fo ma ngi leen di nuyu ma ngi nuyu pa bi di nuyu maire bi di nuyu sama famille yépp ñepp ma ngi leen di nuyu arafat ñepp ma ngi nuyu wa arafat papa nar nak papa waaw momit mi ngi nonu papa nar bëgg ah bëgg xaaliss borom touba touba touba dar ko dos cosmétique ma ngi ma ngi nuyu bëgg xaaliss ak soxnam moom it soxnaa gis sama turandoo yaay. yaa waaw maa ko jëli ji. indil ko maa ngi koy nuyu. Ah. papa damaa a fay mënu ma fay. ma ko gis nga sama baat bi sax dafa dee dama kontaan. bilaay dama kontaan lii rek lañ ameel quartier bi. yàlla na ñëpp bëgg rek. aduna mu solo. aduna mu solo na ñëpp bëgg. football nañ bien vrai que difficile na ci match bi xam naa tamit euphorie bi jàpp na booy yi joué wuñ seen valeur. bien vrai que eu une certaine valeur mais on a eu beaucoup d'occasions Ils nous rater. raté. peut être que match parce que maintenant hold up non match match le président de Fama il n'a ménagé aucun effort. billahi lu def match bi ñu koy Nous bu ab gox da koo soxla gox daf koy soxla ñu mel ni ñoom ñoo xam ne si yemul si loolu dañuy jàpp ci biir gox bi ñooñu gox bu ci gox bu nekk bu ci amoon fukk rek wala téeméer rek fukk rek sax laay wax téeméer bari na Sénégal jëm kanam. ba pare moo mayewaat match bi pour euh, retransmission bi à téléspectateurs yi man ko am moo moo Pape euh, euh, xaritam. moom loolu lool tuuti na sax retransmission de match tuuti na li muy maye te kenn du yëg sax moo ëpp moo ëpp daal la ko yàlla fay xolam fi mu bëgg àggale équipe bi suñu objectif ñun. on l'a dit, du sac zonal. On a un objectif départemental, écrire notre nom sur l'histoire du football jusqu'à ñun loolu mooy suñu objectif Du sax li, mais yàlla nañ ci dem ak ndànk te yàlla may ñu ci ndam yàlla may ñu ci ndam mbay mi ko sumbu yalla na ko yalla may ba mu jël départemental ñu mën a dem régional di représenter le département. on a les capacités hein, am nañ encadrement bi nit ñaa fi ñepp ngi fi ñepp ngi fi les coachs sont là jaloore dafay structuré structuré eh, bo bo boo xam si bilay dafa jéggu dayo manqué wuñu dara les représentants d'Agel sont là les représentants de TFC moy les deux grands clubs phares du département ils sont là dans le staff ils sont là dans le staff ça veut dire que donc ça veut dire que donc luñu bëgg ñun war nañ ko mëna am suñu bolo comme niñ ko défé ni te nag xam naa ne continuer parce que nak li ci kanam raw li nañ ko léegi noo innovation de taille bi Galaxy def ren si Galaxy chapeau à Galaxy parce que kenn le stress fan année. match surtout diaspora Nous sommes soxla où nous mel Nous di sur une culture di département de Rufisque di sommes dans Rufisque da Nous gis ku Europe pendant plus de 10 ans nous lu xew ci mais grâce à Galaxy TV day am ay à yoo ne dit ay kanam yoo la c'est une fierté Je nit content parce que nit ki amul

mais nag ñu leen koy wax ci région bi ngeen dem ba ci kanam ci région de Dakar ngeen dem ba ci kanam ba télé bi gëna a dëgër borom timit nga xam momit même chose di le président Assane Sarr ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yalla may ko gudd fan yalla may ko gudd fan ak wër ak am-am ak mën-mën momit am amam njariñu dëkk bi la njariñu tëngéej la du njariñu ndar gu ndaw kese mais njariñu tëngéej la yalla ko ko yalla defal momit it yow ak Alpha 6 nak mom mention spéciale billahi grand alpha. mention spéciale. mention spéciale bi ñu koy décorer dama ne décoration yi ñu joxe fii yëpp bii bii moo ci ëpp symbole. moom bosom. moom bosom moo ci ëpp symbole parce que lu ne def na ko ci département bi di raam ba yàlla may ko muy ñu koy déglu di kii daal yàlla na ko yàlla defal jàmm moom it. waaw na ko yàlla defal jàmm kontaan naa ci Galaxy TV nag. Galaxy TV ca. amel nga ma ceebu. ceebu pitax de ceebu pison nga ma amee. loo bëgg rek waxal. <laughs> loo bëgg rek waxal donc madame Amar amal nga ma ceebu pison maa ngi ñëw. loo bëgg rek waxal toogee ka Sangomar. Ah, donc Seynou euh, Seynabou donc. Euh, ah voilà. ah l' de but. <laughs> Ah, donc euh, c'est l'excellent gardien de but euh, de l'ICA Jalooré qui n'a jamais euh, marqué encaissé de but d'ailleurs lors de cette saison 2023 a donc un ban sentiment nga am le meilleur gardien de la zone 1B. bon damay bu di gërëm di nuyu di sant sama yaay di santaat sama yëkkati sa baat di sant sama yaay di santaat sama yaay bu baax a baax a baax bon di remercier effectif yu Jaloore supporter dirigeant comme sama gars yi jour yi bon lii buñ ko gagné comme du ma ne trophée individuel trophée collectif la parce que ñun ñëpp ko jouer quoi donc euh, ñun ñëpp ko mérité waaw donc euh, lii moom dama si am mbégte trop defoon naa ko contre defoon naa ko bi may nekk dóor fëpp mais finalement final laa mujjee encaissé ñu gagné ma donc. Euh, dañuy gën a redoubler d'effort rek waaw. Ah, donc euh, lan ngay wax euh, ci télé bi nga xam ne mooy la Galaxy TV à Sénégal. li ma leen di seetaan ba 2 heures du matin. Ah! barki Seydina Mohamed yal na ngeen yàgg teeku. amiin billaay wallaay. amiin yow tamit yàlla nga doon euh, un gardien international donc yaakaar naa ne c'était le meilleur gardien de la zone 1B de la saison 2023 donc mu ngi noonu à grand. Donc c'était Niabali, euh, le meilleur gardien de la zone, euh, de la zone 1B euh, de cette saison à Krandiaï. Mabaila, le meilleur joueur donc on va regarder ici le meilleur joueur de la de la zone 1B de cette saison. car il est euh, quelque part. Euh, donc euh, on t'encourage hein? Donc c'était difficile cette rencontre bien. Vous avez bien, vous vous êtes bien débrouillé, mais malheureusement, comme nous fait dit, final, qui ne jouer, nous avons gagné. a gagné face à l'équipe de est modi à Dialloré Donc, l'an ça sa ASC. On a tout fait. ndax ASC bu demee beeg si fii c'est grâce à nous quoi ndax 2009 ba léegi nii daanaka mu ngi soog li mu ngi soog am lii daal ASC bi kon daanaka duñ dem quoi yëpp équipe bi loolu di si dee su ma damay wax ab su voie équipe bi joueurs yi fi nekk ñëpp nee nañ kenn du quitté dañuy réglé ne il faut ñu accomplir mission bi ndax li nekkul li dañ quoi ñu jëloon a jël coupe bi ren mais déwén nga xam li koy xaar quoi. inchallah inchallah donc on vous souhaite une bonne euh, continuation comme nous l'avons dit, rek bu c'était euh, votre première année en dem finale euh, souhaite on vous souhaite que l'année prochaine en dem finale jël coupe de toutes les façons on vous encourage Comment nga gisee Galaxy TV Sénégal moom laa frère Papa Laay waaw Papa Laay sama frère mooy sama mag uh-huh. fay liggéey surtout moom mooy sonal taw si kii bi uh-huh. si kii bi rek lu nekk wax na ma si nag YouTube fépp dama koy topp ba suma ma siraan ñeneen ñeneen ma si finance sax wala ça dépend bu dul finance sax moom laay moom laay ëpp lu may tuuti quoi. donc jaajëf donc ñu ngi lay souhaiter bonne continuation dégg donc euh, année à Euh, mu nekk euh, ren euh, sa première année ah nga yor deuxième année nga yor la présidence daaw nga ñëw doxul ren nga ñëw nak def renforcement nga jël li nga xamné modi la finale mu nekkon match bo xamné c'était très serré mais heureusement hein, pour l'ASC Jalooré nga jël ko ban sentiment nga am tay wa mais avant tout dañuy sant yalla rek parce que li metti woon na trop mais buñu yalla joxondo ñaar yëpp dañuy sant yalla di gërëm joueurs yi di gërëm supporters yi parce que affaire bi metti woon na trop trop trop du suñu njàmbaar nag. parce que yàlla la parce que ay xale lañ daaw lañ si nekk ak ren yàlla defal ñu li kon dañuy def lu dul sant yàlla di remercier quartier bi metti woon na trop mais xamoon nañ ne fii lay mujj. nga nekk un jeune un jeune di nga ñëw euh, yor équipe bi nga xam ne euh, moo di ay ASC Jalooré lan ngay conseil yeneen jeunes yi nga xam ne ñu ngi nekk ci quartier yi. parce que gëm sa bopp rek àdduna dara gis nga nit da gëm sa bopp amul xale amul mag gis nga nit da am objectif na lii laa bëgg. soo ko bëggee rek yàlla la ciy jàppale mu doon ay boo yoo xam ne ay boo yu baax lañ ñu bëgg ma te yàlla tax gunge ma ci guerre bi ñuy samay classe ah.

merci président félicitations Nous les félicitons féliciter euh, c'était le président de l'ICA Dialoré euh, donc euh, dañuy dello antenne bi Alpha 6 mu avons ak suñu téléspectateurs yi nga à travers la galaxie TV Sénégal. Voilà, donc voilà. l'opéra de la ah, grande finale ah, euh, entre l'AIC et l'AIC. ñu bàyyi la nga xam ne ah mooy sama sama ñaari journaliste ak kan mooy Paco Boy bu joxe maanaam c'est impression après euh, la finale Les spectateurs yi nga xam ne ñu lay seetaan à travers la Galaxy TV en Sénégal waaw avant tout ñu ngi kontaan parce que commencer nañ ko bismillah terminé ko si alhamdulillah et que yàlla def que sens moo joué et que a gagné on a assisté à une très belle finale pour toutes les deux équipes vraiment surpris de l'équipe de Galawar qui ont montré une jeu vraiment vraiment à la hauteur de l'attente et je pense qu'aussi aussi il la finale mais à la fin c'est Dieu qui décide il faut accepter et je suis très content. donc lan ngay wax ci euh, Galaxy TV Sénégal Moi télé euh, pas à Ndiaye. Oui, télé pas à à ak bi donc maa yàlla ngeen yokk rek parce que ñoom ñaar saa yi boo duggee seen kër loolu merci. On vous souhaite une bonne continuation. Euh, donc, euh, c'était tout euh, pour ce soir. Euh, ces rencontres, a la grande finale de la zone 1B. Bien sûr, nous opposer là, à Dialore et c'est Donc, Alpha, dans Delo, délo antenne break, nous les téléspectateurs. Il y a voilà, donc merci, merci à euh, Senebou euh, merci à les à Chini Tesbatate, scène finale,

Diaw Doudou Gueye ah, ah, mooy jaajëfal ah, Akra Ndiaye di jaajëfal kenn mooy Seynabou Diouf Ndaw jaajëfal samay cameraman comme kan leen mooy Boutour jaajëfal Pape Laye Ndiaye jaajëfal kenn mooy Mbaw jaajëfal le grand réalisateur le meilleur de sa génération kenn mooy Assane Ñi ak suñu téléspectateur ñu leen di jox rendez-vous inchallah suba si beneen finale muy la finale de la zone 2A euh, du président ALC noonu la doon si diggante ah, jeunesse amicale de Darou Salam ak ah, ki nga xam ah, bu Pencum Darou Mouhty ce sera demain sur la télévision Galaxy TV Sénégal télé bi nga xew si jamono donc rendez-vous demain inchallah